哎。 Euh, euh, très, cher téléspectateur chers euh, téléspectateurs de Galaxy TV à Sénégal bonsoir à ngi leen di nuyu fii ci pour faire transmission en direct bu dernière troisième et dernière journée mu nekkoon match retard euh, ci diggante olympique Misira ak euh, Castor donc euh, match bi dama joué woon nañu ko mais ngeen xam ngeen ne à Castor mo mëne par un but à zéro ci première période bi après courant bi coupé ci Stade Ngalandou Diouf donc ñu dem 45 minutes après coupure bi xam ngeen ne bu fekkente ne courant bi ñewatul centrale central fay obligé arrêter à rencontre bi donc ñu renvoyé ko tey nag la koy jouer à fichier Sangal c'est parti Alpha entre euh, euh, autant pour moi c'est le bouc autant pour moi a ah, di a yalla Alpha rek a may ko Il yaram bi mo xaw a sudante ñuy ñaan yalla may ko a à bu Diouf Ndaw donc c'est parti pour euh, Olympique à Missira face à Kassor mu nekk un match capital pour les deux équipes parce que ah. si Olympique de Missira perd face à Kassor, il sera éliminé mhm. ah, si aussi à Castor perd face à Olympique de Missira par 2 buts à 0 à l'équipe de Castor je crois qu'il sera éliminé aussi. Mhm. donc mu ne mu un match boo xam ne a score boo xam aussi bu entre les deux équipes à euh, Ndargu Ndaw à moom la éliminé dès les premiers tours donc match bi Amna un enjeu pour ASEC Ndargu un am enjeu pour Castor ak ki nga xam olympique à à Sénébou. Euh, merci à Ron di di la nuyu di la jaajëfal du nuyu suñu téléspectateurs yi nga xamna ñu ngi seetaan à travers la Galaxy TV Sénégal comme ni ko waxé rek euh, tay mu nekk euh, mën nañ wax la deuxième rencontre entre les deux équipes parce que première rencontre bi ni mu jeexee woon ñëpp xam nañ ko y avait coupure de courant Takastor mo mëne won par 1 but à 0. ñu koy rejouer nak tay fi ci stade Ngalandou Diouf entre l'équipe de Castor et l'équipe de Olympique Missira ballon possession avec l'équipe de Castor euh, Charlemagne. Euh, Charlemagne, Moudjor Kozuma et la balle sort en touche en faveur de l'équipe d'Olympique. La touche pour l'équipe de olympique de Misira. Euh, touche pour Olympique et c'est le numéro 7 qui va jouer à la touche en faveur de son équipe avec Olympique. Toujours avec Olympique. Et c'est parti euh, repoussé, euh, ballon repoussé euh, par le numéro 6 de l'équipe de Castor. Récupération du côté de Messira et l'arbitre siffle une faute en faveur de l'équipe de Castor sur Baïlaï le numéro 2. Baïlaï c'est le buteur maison de cette, équipe de cette à Castor. Ah et c'est parti moom sax mo dugaloon ci match bi nga xam mom lañu arrêté woon moom la ñu arrêté woon le jeu euh, bi coupure euh, amee euh, c'est parti avec Bayal ballon avec Bayal arbitre bi néna dañ ko wara rejouer waat. néna dañ koy tek ba mu taxaw. waaw nañ tek bal bi ba mu taxaw bal arrêté la la mo ngi nonu et c'est parti. ballon en possession avec l'équipe de Castor avec son numéro 6 jox ko Bouba Bouba mo ngi xol ku koy jox mu delloo ko le numéro 6 de l'équipe de Castor. Il fait un centre au niveau du rond central. Ah, récupération du côté de l'Olympique. Attention à cette balle. Toujours avec l'équipe de l'Olympique. Balbi. Ah, toujours avec le numéro 6 de l'Olympique de Misira. Mongek Balbi Belegi. Euh, il fait un centre. Attention. Et la balle a été repoussée ah, par la défense de l'équipe de Castor. C'était trop risqué, à, euh, de la part, du défenseur central et numéro 6 de Castor. Vous traversez le ballon. Le ballon est traversé. Vous êtes du côté de la Vous avez vous hauteur. Surtout. Voilà, vous traversez. Vous traversez. Vous avez une hauteur sinon dañ intercepté action attention euh, ballon avec euh, l'équipe de Castor attention à cette balle repoussée par Bayal au niveau du rond central centre euh, du côté de misira attention balle bi toujours ci côté Castor attention récupération du côté de misira attention à cette balle avec Bayal ballon avec Bayal et l'arbitre siffle une, une touche en faveur de l'équipe de Castor. c'est Bayal qui va jouer la en faveur de son équipe. tey a Castor. changé. en soutien. voilà en soutien derrière l'attaquant voilà c'est ça. Mais non, changé. Attention à cette balle avec l'équipe de Castor. Numéro Balbi avec son numéro 20. Il fait un centre et la balle a été repoussée. Récupération avec Charlemagne. Toujours euh, et L'expérimenté. Djornoko, le numéro 20, il fait un centre. Attention à cette balle. Et, euh, ça passe. C'était Farah. Euh, c'était Farah, oui. ça passe sur la barre transversale mais des camps même, de Missira. Mais c'était quand même bien joué de la part de Charlemagne. Ah bien joué de la part de Charlemagne. Voilà. C'est maintenant en position avec l'équipe olympique de Misera avec son gardien joxna récupération du côté de Castor ñu koy récupération du côté de Castor avec Farah récupération avec le capitaine maintenant le numéro 17 de l'équipe de Olympique il fait la passe au niveau de l'entrejeu récupération du côté de Castor avec Alune Samba ballon avec Alune jox Bayal euh, toujours avec Bayal Bayal jox ko Zuma mu Bayal il fait le centre au niveau euh, du côté euh, gauche récupération et la balle sort en faveur de l'équipe de olympique de Misera. C'était bien joué de la part hein, de l'équipe de ah avec cette euh, récupération ah par Aliun Samba. Le capitaine de l'équipe. Nous jouons, nous, en forme de triangle. Euh, ballon repoussé, euh, toujours avec Charlemagne. Ballon avec Charlemagne. Il fait la passe au niveau de l'entrejeu. Djornoko Alune. à' Carlos. Carlos, il fait un centre. Attention à cette balle. Euh, et directement entre les mains. Et la balle. Euh, Quelle faute du gardien, de, l'équipe de Olympique. Quelle faute du gardien de but de l'équipe de Olympique. Il était bien parti. Ah Ce gardien. Mais malheureusement, mon euh, Modougal Balbi. ndax je ko côté, mais pour moi bal bi dafa génn. je nga Seynabou lii li un manque de concentration de concentration la part manque de sérénité de la part pourtant ah, il était bien parti. Euh, ah oui ah oui vraiment vraiment erreur la voilà. Euh, Et euh, l'équipe de Castor vient de marquer son premier but. Alors que l'Olympique est en train de jouer un match voilà, capital, un match important. Surtout. Donc, un manque de concentration, Mnachi manque de euh, de de de lucidité am aussi ah, ci voilà mais espérons que à erreur bi du tax mu génn match bi euh, Accra hein, c'était bien joué de la part de Carlos non c'était bien joué sous le centre de Carlos xam nga Carlos son attaquant de pointe c'est le numéro 10 c'est le numéro c'est le numéro 10 c'est l'attaquant de pointe de cet après-midi c'est pas Masser c'est Masser xam nga Sayer xam nga xam nga tay Fara dañ ko dougal au niveau de l'entrejeu mhm. mu nek en soutien derrière à l'attaquant de pointe mhm. tay attaquant axial bi Masser la mhm. Masser moy attaquant axial bi donc moom mu ngi doon tenté xam nga xam nga mbëkku Masser bi dalul dalul épaule bi la dal loolu moo tax mi dalul donc le gardien premier but aussi il a très mal jugé donc avec manque de concentration et tout mais il erreur aussi des am mais il euh, na na de concentration et puis n'est ko motivé, parce que buñ ko bàyyee ne mën pas génne match bi buñ ko pas nii euh, Seynabou il ne peut matcham waaw le gardien de but. donc 1-0 pour l'équipe de Castor attention toujours avec Castor. Avec Zouma qui tente de passer ballon avec Zouma Zouma a ah, une faute. Ah oui, il est très euh, mobile ce garçon. obtient une faute en faveur de son équipe. Il est technique, il est euh, mobile. toujours euh, Bayal qui va jouer la faute, le latéral droit de l'équipe de Castor. La femme ni Farah donc c'est maa ngi donc le, milieu, le, milieu, le, milieu, défensif de Castor, c'est un, un militaire très technique. Toujours avec Bayal. C'est un va militaire jouer très la faute en faveur de son équipe. Attention, c'est parti. Farah Monjoué à la faute. Attention à cette balle et sur la barre transversale des camps de olympiques de parce que le gardien de but... Euh, il n'est pas encore dans, son match. Ah il a tenté un tir et c'était cadré. Ah il n'est pas du tout concentré. Donc, euh, Attention à cette balle. E-, a fait erreur quoi. Euh, Charlemagne Charlemagne il fait le centre récupération du côté de Castor avec Bailay ballon avec Bailay qui tente de passer Carlos ballon toujours avec Carlos récupération du côté euh, de Olympique c'était bien joué de la part de la défense de l'équipe de Olympique de Missira. Bien joué toujours avec Olympique, récupération par Bouba et la balle sort en touche en faveur de l'équipe de Castor. C'est Carlos qui va jouer la touche. Surtout ça. Euh, ballon avec euh, Bouba. Bouba Djoknoko. Hassan. Euh, Mohamed du moins, excusez-moi. Récupération euh, du côté de Castor avec Alune Samba. Alune Samba et à faute. L'arbitre siffle une faute sur Alune Samba qui a bien joué. Expérience, le capitaine technique Alune. Le capitaine de l'équipe de Castor. Ah, il est très technique aussi. Toujours avec Alune. Il est mobile et il est intelligent aussi. Il est très intelligent. Ah oui, Alune. Attention à cette balle directement entre les mains du gardien de l'équipe de se concentre davantage, le gardien. Mhm teg nañ bal bi ñu ngay jouer récupération avec Carlos Carlos il fait la passe repoussé euh, par la défense ñu toujours ci défense bi récupération euh, du côté euh, de Olympique avec ce il n'est pas du tout serré Seynabou moom il n'est pas du tout serré, le gardien de but de Missirah il faut qu'il se concentre il faut qu'il reste dans son match c'est un match important pour son équipe Seynabou attention du côté de Missirah sur cette touche touche pour Olympique. Touche pour Olympique attention Attention cette balle. Euh, de famille dara amul arbitre dara amul euh, ballon en possession avec euh, l'équipe de Castor avec Zuma. toujours avec Zuma. Mujorko Ahmed Mujorko Charlemagne il y a un blessé de l'autre côté. y a un blessé euh, de l'autre, euh, du côté de Misira Mais Alpha, euh, euh, euh bout Wow. parce que mhm. donc la donc mais vraiment ñu koy bon rétablissement. voilà c'est ça le président le vice président de Castor est en train de nous suivre hein. ah, mais voilà dafa dem côté Fouta mais mu ngi mu ngi mu ngi ànd ak ñun à travers Galaxy TV Sénégal xam nga ak Galaxy nag boo fi nekk boo fi fi nga Galaxy boo fi nekk boo fi nekkul yëpp man nga ànd ak ñun donc euh, Ousmane Ba euh, directeur général bu bu Ba construction aussi euh, ñu ngi kaa nuyu. ñu ngi kaa nuyu Chéri Adja di nuyu aussi son ébé frère Makhtar Diallo nga avons moy borom Sangomar. mon mo a ñëw ak ñun demi-finale C'est donc c'est l'ami intime de Ousmane c'est son partenaire aussi. donc ñu ngi préparé ça, di joxe ay euh, euh, pas subvention mais di joxe ay approché équipe yi. yi dem demi-finale pour euh, remettre leen ay ay ay enveloppe symbolique. donc ak ay jeu de maillot. donc loolu à Diallo borom Sangomar mo aussi Andag, son frère Ousmane Ba le vice président bu ASC Kassor nekk aussi directeur bu Abba à construction donc ñom aussi paré nañu pour accompagner ci 20 ci ci ci ci ci ci dix euh, ci demi finale yëpp seen bu jof Ndaw inshallah à partir de demain lay démarrer. Mhm. donc merci encore une fois de plus à à, à Ousmane Ba Chéri Adja. waaw di nuyo euh, suñu téléspectateurs yi nga xamné ñu ngi ñuy seetaan. ñu envoyé message à Galaxy TV à Sénégal. message message yaangi taw Oumy Ndaw. Castor. waaw cette balle xam nga. ballon avec Carlos euh, Mouri, ngi essayer euh, dial euh, attention avec Carlos toujours récupération du côté de Misera contre-attaque du côté de l'Olympique de Missira et l'arbitre siffle une faute en faveur de l'équipe de l'Olympique sur le numéro 17. Effectivement, c'est le numéro 17 de l'équipe de l'Olympique de Ah oui, Olympique est en ah, train de pousser. une faute en faveur de son équipe. Ah oui, effectivement, mais euh, Olympique est en train de pousser à euh, pour essayer de revenir dans cette rencontre. Mhm. Pour essayer de revenir dans cette rencontre, et c'est de bonne guerre parce qu'il faut que euh, Olympique gagne cette, rencontre pour gagner en deuxième tour. Attention. Ballon repoussé euh, par la défense de l'équipe de Castor. Récupération de, de Castor avec Zouma. Attention à cette balle. Moundir Kofara. Euh, Farah fait la passe. C'est euh, Charlemagne. Ballon avec Charlemagne. Attention, il fait le centre. Attention avec Alun Samba qui tente son tir. La balle a été repoussée par la défense de l'équipe d'Olympique. Récupération avec Bailay. Ballon avec Bailay. Djornoko Zouma mu Carlos Carlos delloo ko ci ginnaaw jox ko ah, Bouba Bouba def la passe au niveau de l'entrejeu jeu jox voilà Bouba ah oui toujours avec Bouba très bon milieu terrain très technique très mobile il fait le centre euh, centre ballon repoussé attention avec Bayal Bayal qui fait la passe. Charlemagne. Attention cette balle ah, directement entre les joué. gardien de l'équipe euh, oh, C'était euh, c'était bien joué de la part euh, de, Bayal. de Bayal qui a ah, fait une belle sortie. Ah oui pour redresser. Ah oui, pour retrouver son, son, partenaire, d'attaque. oui, Charlemagne qui était bien placé. Penda Diop. Heureusement que le gardien débute.

Euh, donc euh, toujours en possession avec l'équipe de Castor. En tout cas, Castor est en train de pousser euh, pour essayer de, marquer un deuxième. Parce que aussi, ah, il faut que Castor double le deuxième. Il faut que deuxième but pour se mettre à l'abri. Voilà, c'est ça. Parce que à ah, Olympique, pousse pour Récupération du côté de Castor avec Charlemagne. Il fait la passe et à faute. Euh, faute sur très bon début de match de Charlemagne match olympique ñu ngi pousse. Euh, c'est que bi seen gardien bi def rek moo leen porté. non non non ñoom ñu ngi ñëw mais xam nga psychologiquement leen di jàpp waaw daf leen di jàpp voilà parce que bii bi dafa teel a te mën nañu wax ne euh, par même match bi passe c'était comme ça. waay waay nii la bii bi dafa teel a dugg. boobu dafa teel a dugg boobu tamit à la cinquième ou sixième mm-hmm, minute mm-hmm, de jeu. Euh, toujours avec Castor, avec Farah. Farah, il fait le centre. Attention, repoussé euh, par la défense de l'équipe olympique. Ah Belle couverture de la défense de Olympique de Missira. Ah, oui, Sur cette euh, balle, sur ce centre de Farah. Il ne son gardien de assurer. Il mais il Il faut Il Il faut Il Il assurer. Il Il faut ballon bi. Mm-hmm. gardien bi ko parce que gardien bi match il faut mu tey ñaari match mooy am Belzo Thioub benn match du moins mooy am euh, rencontre bi rek la ñuy joué tey moom moo desoon ci euh, ci euh, match de poule yi et c'est parti ballon en possession avec euh, l'équipe de Castor, avec Alun Samba qui fait la passe. Euh, Djornoko Masser, euh, récupération du côté de l'Olympique. Attention à cette balle avec son numéro 17. Toujours le numéro 17. Récupération avec Bouba. Bouba ah, toujours. Oh, quelle défense! Djornoko Masser, Moudjorko Alun, Alun Djorko Zuma. Bien attention cette balle avec Zuma. Oh, ce garçon, il est... Oh, il est excellent. Toujours avec Farah. Farah, Farah, Djornoko, attention et la balle l'arbitre siffle il fallait jouer simple il faut être simple et efficace ah, merci à Belzo merci à toi suñu téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan. ñu remercier bu baax di Et c'est parti, ballon en position avec l'équipe de l'Olympique, avec son numéro 7, le numéro 6. Euh, numéro 6, euh, Ah oui, la part de Charlemagne qui est présent. c'est maintenant avec le numéro 7, Babacar, qui va jouer la touche en faveur de son équipe. Manga, Babacar Manga, ballon repoussé euh, par Alioune Somba, toujours avec euh, Olympique, toujours avec Olympique ballon avec Olympique. Avec le numéro 2, le numéro 2, Elage. Defna la passe, récupération du côté de Castor. Euh, Bayal récupère la balle, euh, Elage. Et il y avait Elage, Elage, le gardien de but euh, de l'équipe euh, de Castor. Moudjorko Bouba. Bouba fait la passe au niveau de l'entrejeu avec Bailay. Ballon avec Bailay. Récupération du côté de l'Olympique avec son numéro 17. Toujours avec ce numéro 17. Hors jeu. Or, je euh, signalais par l'assistant numéro 2 attention à ce numéro 17 de l'équipe de l'Olympique à Cron. Ah oui, ah euh, Depuis tout à l'heure, mu ngi def euh, sortie bar. baax te mën am dara bu ñu c'est un joueur intéressant parce que c'est un attaquant qui est qui est, il est très rapide il est, très, rapide. C'est un dribbleur aussi. Voilà. Et à chaque instant. Après ay sortem day Ah il peut faire la différence face à la défense de Kassor. Donc il faut que la défense de se reste et concentrée parce que moi je suis bien bi mhm. parce que olympique mën na Parce le euh, numéro 17. il est intéressant ce jeune olympique euh, de Missira. Tcherno Mbatch. c'est Tcherno. Bien joué. Attention, euh, ballon avec Charlemagne, ballon toujours avec Charlemagne. Charlemagne, il fait le centre. Attention, c'était. Oh là là, la tête. De Farah. De Farah. Et euh, c'était pas cadré. Mais quel joueur euh, euh, encore à Charlemagne qui a fait la différence face il a de l'expérience aussi. Ah oui, il est en train vraiment. Charlemagne. Ah, mais il est dans son match. Voilà. Il est dans son match. Il est en train vraiment de faire un très bon début de match à Charlemagne. Ballon avec l'équipe olympique. Chéri Fandao. Chéri <laughs> Récupération du côté de Misera. Attention avec son numéro 6 et l'arbitre siffle une faute. en faveur de l'équipe euh, de Missira aussi sama sama sama yaay bu ndaw. mu ngi lay seetaan Ana Cissé Ana Cissé waaw xam nga moom sama yaay la. voilà di ma di sœur ci Charlemagne waaw sama yaay la donc ñu koy ñu koy ñu koy jaale papam waaw Pape Cissé nga xam ne bi fi jógee léegi yàggul. Mm-hmm. donc ñu koy ñaanal rek. yàlla na ko yàlla di ko yàlla yërëm te jéggal kay bàkkaaram te wutu ci njabootam. waaw ah, wutu ko ci njabootam papa ju papa ju baaxoon. voilà c'est ça ah, waaw ku bëggoon aana ah, bëgg njabootam yëpp. waaw doonoon xarit. Mm-hmm. donc vraiment ñu koy ñaanal rek fu mu dem gënal ko fu mu jógee té yéene yi mu amone ci njabootam yëpp lu baax yalla na yalla sama borom wuutu ko ci té mottalil ko ko. Euh, merci. Euh, donc, Alain Dour, Nena, vous avez euh, le bonsoir de votre collègue de la radio Tempo FM. Ah, Il nous suit euh, depuis euh, Tempo FM de la ZIAR, de la ZIAR de Fol. Alain, oui. Alain Andour. Alain, nous sommes ZIAR, Boba, Tempo FM. Dour, du moins. Ah, Alain. Nous sommes de passage, Babacar Sek. Babacar Sek, oui. Euh, l'infatigable Babacar Sek. Ah oui de Tempo FM. Euh, FM. Euh, Babacar bu bu Babacar Galaxy TV. Babacar bu universel. il est sans façon. Ah, bah le buteur, oui, c'est Massayer, ah, c'est Massayer qui a marqué le but euh, de l'équipe de Castor. C'est le fils à Malefay. Ah, l'artiste. l'artiste. c'est parti avec l'équipe de Castor, avec Farah, ballon avec Farah. Fala qui tente de passer à Djurno Il fait la passe sur Charlemagne. Attention à cette balle avec Charlemagne. Eh, Charlemagne toujours. Il fait la passe. Oh là là. c'était ah, bien parti euh, malheureusement Euh, bal bi dafa passe bi dafa gaaw waaw dafa gaaw xam nga euh, vitesse bi mu doon demee doon daw voilà moo bari loolu moo tax moo tax Charles mënu ko redressé voilà mais li mu bëggoon mhm. xam nga ñoom ñëpp dañu daw dugg daw ci premier poto bi deuxième poto passe kooku non non am na ko fa ne uh-huh. bàyyi nga fa mom bàyyi la doon passe mu tromper vigilance ñep malheureusement pour mon vitesse su ballon bi mo bari mais c'était bien encore bien joué encore une fois de plus de la part de euh, de Charlemagne en tout cas à Charles euh, dans cette euh, début de première rencontre mo mhm. gëna a bokk na ci joueur yi gëna a ko ci côté Kassor mook le milieu défensif le numéro 17 Mariam Ndiaye mo ngi lay nuyu Mariam nee sama goro contane na ci liggéey bi Mariam Ndiaye Mariam Ndiaye Nena, merci pour ce travail exceptionnel que vous êtes en train de faire. Mhm. Nen na nga. ah Mariam nous sommes koy goro boog goro ñu ngi lay ziar. ah. <laughs> goro ñu ngi lay ziar bu baax a di ci donc euh, c'est reparti avec euh, Castor euh, Zouma ah, toujours avec Zuma, il fait la passe jox Farah, ballon avec Farah, mu ngi xool euh, avec Farah et la balle sort en touche en faveur de l'équipe de Castor. Euh, là, Farah euh, ne éviter du tout balle. Il faut que le jeu soit simple. Hein? Il faut que je... parce que poste que je jouer ni euh, poste téye balle. déedéet déedéet xam mm-hmm. Farah attaquant la. Uh-huh. motax mu tam lolu uh-huh. mais bu nekkee milieu terrain bu nek ci ginnaaw attaquant yi da nga war di gaaw a bàyyi voilà il faut il faut euh, lâcher euh, trop vite. Euh, la balle mm-hmm, mm-hmm. permettre ay say coéquipier ñu mëna am dara. sur nous boko téyee da ngay may ñu replacer wu. replacer tout à fait voilà. xam nga moom bu fekkee da nga jël balle bi rek sànni day kase rythme rythme benen adversaire. non xam nga xam nga problème mu xam nga xam nga fara attaquant la da fay nek attaquant gauche wala droite wala axial mom loolu la tam donc beaucoup de doublés comme milieu terrain Madame comme milieu offensif mu derrière l'attaquant. attention à cette balle avec Zuma, ballon avec Zuma, euh, euh, Carlos Bayray récupéré la balle il fait un centre attention avec Masser euh, le pied et ça passe à côté du poteau. C'était bien joué de la part de Bayray. bien joué de la part de Bayray avec ce centre. ah oui attention très bon centre. Attention à la défense de l'équipe l'Olympique. Mais Massaer aussi, il faut retourner le ballon bien. Hein. Il était bien placé. Ballon avec Bouba, toujours avec Bouba. Et l'arbitre siffle en jeu, ah, signale en Mais, L'assistant numéro 2. waaw daf ko eh, occasion nette parce que gis nga mhm. match bi. match est le match dafay mhm. donc 14 mo jiitu mo dominer, mo largement ci possession. Mhm dominé euh, ci ci conservation ballon bi. Mhm. maîtrise dans le jeu. Mhm. moo ëpp ay occasion à euh, début. Mhm. donc mais bi but le double, te but. dafa xaw a néew. donc match bi basculé basculer à tout moment parce que son adversaire est venu ñëwaat ci match bi. donc je suis dëpp rek mi-temps ñëwaat nga gis beneen beneen visage bu Castor gis beneen visage. Euh, bu olympique donc Castor na na profité ci temps bi ne ci temps forum ni na profité exploité que jéem a le maximum de buts possible. parce que moo gën a wóor. Ballon en position avec l'équipe de Castor. Attention à cette balle. Quel joueur euh, Alun Samba. Ah non, non, non, non, le numéro 17, Émile euh, récupérateur. Non, il est excellent à Sénabou. C'est Zuma. Euh, non, c'est un joueur euh, excellent. Il est, il, est, il est solide défensivement. C'est un ancien joueur de Génération Foot. Ah, il a été formé par Génération, Génération Foot. Ah oui, alors ah, Zuma. Alors Zuma, Diarna Génération Foot. Xam nga boko xolé da ngay xamné amna formation mhm. parce que ben il est solide défensivement deuxièmement il est technique mobile na intelligent intelligemment c'est-à-dire bu bu dukkër gi en position de sentinelle devant la défense mhm. mais ballon a yëpp de ci moom lay pour surtout voilà il daf vraiment daf orienté normal tantôt à euh, gauche voilà, à droite wala mu à sur salutations du côté de Castor avec euh, tonton Ibou Ibou Gueye. Euh, Ibou Gueye Ciss. waaw ah, tonton Ibou ñu ngi koy nuyu bu baax a baax bu baax aussi mooy envoyé message. Baye di ko nuyu. Baye Daouda. mu ngi noonu euh, donc le grand euh, libéro. di nga ziar ñëpp di kii mu ñuy laaj. Alpha moom xam nga moom kii la moom Ben Abdoulaye Thiaw moom Alpha lay laaj. waaw Alpha yaram bi moo xaw a naxari moo xaw a naxari. voilà mu ngoog fatiguement la rek. fatiguement la ndax li mu cumulé dafa bëri. voilà c'est ça Alpha toujours voilà dañ koy reposer voilà mu noppalu donc dañ ko noppalu. ba ba wala vous revenir en force. Inshallah, inshallah. Alpha Mom, c'est le c' de tous les reporters du Sénégal. Alpha Mom, le reportage amu ci morom Ibrahim la. Ibrahima Cissé nee na Castor évite la surprise si tu ne marques pas le deuxième but. ah oui ah oui il faut que euh, Castor euh, bu bëggee nekk à l'abri dafay dugal le maximum de buts possible parce que fi mu ne moo ci temps te match mais on hein. attention on a basculé. On a basculé à tout moment donc Baye Daouda a aussi Baye le grand libéro le grand défenseur central. Euh, très euh, technique très élégant. ah très intelligent. et beaucoup d'expérience aussi il est très ah rapide ah oui qui a beaucoup d'expérience aussi. et c'est reparti avec Zouma euh, ballon toujours avec Zuma. Zouma a Carlos Carlos il fait le centre. Euh, avec Farah, euh, récupération avec Farah, euh, ballon avec Farah, il fait le centre. Il fait la passe à Charlemagne. Attention, cette balle, ballon repoussé par le gardien de l'équipe d'Olympique de Missira. Ah oui, c'était cadré, hein, Alpha Senabou. Repoussé par le gardien d'Olympique. C'était bien joué. la part de Charlemagne en premier poteau. Mhm. Mais il y avait la vigilance aussi euh, du gardien de but de Olympique qui a repoussé. Qui a repoussé Mais je crois que à Charlie, il était qu'on a position de jeu. Ah, de l'Olympique, il position de jeu. Hein? Il faut que qu'on a balle de Fouguine, pas pareil quoi. Il faut que l'on le juge. Il faut que l'on juge la balle de Fouguine, pas pareil. Donc, 5 mètres 50 là. C'est reparti avec l'équipe de Castor. Ballon avec Castor, avec Bailay. Bailay, récupération du côté de l'Olympique. Du côté euh, de l'Olympique toujours avec Olympique, euh, avec son numéro 12, le capitaine de l'équipe, euh, Gara Djouf. Et il y a faute, faute euh, pour Olympique Et c'est parti, centre. Et la balle sort en touche en faveur de l'équipe de Castor. Merci Ibrahim Sissé, Nena Salam à vous tous, euh, l'équipe de choc. Merci beaucoup. FC. borom attention derrière attention attention avec Bailaï, attention avec avec le gardien, euh, il repousse la balle. Ah, Et ça passe sur la barre 13 à Versal. C'était bien joué, c'était cadré. bien joué euh, de la part de faut jouer en première intention. Il mhm. faut surprendre le gardien mhm. adverse parce que non le surprendrait on. Euh, le gardien de but de, de, de Aseng Dargondaou avec toute son expérience mais Bayla daf ko surprendre parce que le bu est nii lañ ko passe mu bàyyi mu bonde rek. Mhm. mu déclenché donc le gardien il li mu doon mu repoussé waat ballon. bi fait. donc loolu la defaat heureusement de. a de olympique mu ngi ñëwaat ndànk ndànk ci match bi Seynabou Toujours avec Ibrahima Nena Castor est trop fort pour cette équipe. Plus de 20 mais attaques il faut, seulement mais, mais, en il faut, mais, minutes. Mais il faut que nous Il faut nous concrétiser. Ah oui, sinon, euh, voilà. Ah, équipe de bougnoué rek. Parce que équipe basculer. Voilà, d'ailleurs basculer. L'autre équipe peut revenir en force. Ah, bien sûr. Pourtant, nous qui pousse. Bien sûr. Nous pousse. Euh, peut-être d'ailleurs Amagoul euh, Yon. Non, c'est une équipe joueuse. Mm -hmm. Elle jouent. Contrairement à l'équipe Castor Dao. ci bo ren bi dafa am ay joueurs yu am expérience am ay xale yoo xam ne màgg nañu léegi ba pare dañu dañu compétir ñoom ñëpp année bi yëpp ku si nekk yaa ngi joué ci championnat te fa ngay ki titulaire ah. indiscutable junior Cissé c'est des joueurs yoo xam ne euh, junior bu ñuy daje bi namm na la à Accra ah, ah. Euh, junior Cissé euh, stade bi nam na ko muy Kéba Kéba Keita Junior muy Kéba euh, ancien joueur de ASEC Ndargou Ndaw l'attaquant de ASEC Ndargou Ndaw bi dëkk Castor Junior. ah Junior stade bi namm na la. wax ah, nga dëgg Junior fu jouer ren nee na merci euh, Galaxy TV euh, sen liguey raf na nena na nena <laughs> Junior fan la joué ren ngay prononcé lan la. Junior fu mu joué ren. Junior mu ngi benn équipe bu nek au niveau de Dakar. ah ok Dakar la du Kër Massar ou Pikine je sais pas dal mais côté yi la mhm. équipe Jack 2. Ah, voilà il est de Jack Diacksao 2 on me signale euh, que Junior mu ngi Diacksao 2 di fa def aussi euh, de très bons matchs hein. Quart de finale aussi ils sont ils ont fait qualifier euh, cette équipe en quart de finale. xam nga Junior. te bëri na fa nek ñi nga xam ne nañu Tëngéej. xam nga Junior attaquant la bo xam ne. Mhm. am na expérience té mëna duggal. dugal. loolu moo lay wan richesse manam Euh, bi am du côté de Castor. maanaam lii loolu loolu moo lay wan ne Castor dëkk football la. Castor la fa nekk ci ci dafa bari dafa jéggi dayo gis nga équipe bi ni mu am na potentialité trop. mais am na yeneen joueurs yoo xam ne ñu ngi si yeneen équipe yi nekk fa titulaire indiscutable te ay doomu Castor lañu. mën nga citer ñaar rek Baye Daouda doomu Castor la. fu mu dem day fu mu dem nga leen ñaar ñooñu rek boo Ndaw Zal Ndaw. ak ñeneen. ak ñeneen boo a il est euh, il est exceptionnel. c'est un joueur un latéral très défensif. costaud très jeune il est défensivement. Mhm. il est solide mais il est très technique. très rapide très rapide très technique très intelligent aussi.

donc on c'est reparti récupération du côté de avec Zouma avec euh, zuma et l'arbitre siffle une faute. mais toujours toujours Zouma encore Zouma encore. un joueur euh, très élégant un joueur technique un joueur solide. merci Oumy très intelligent très adroit très utile pour son équipe Zouma. et c'est parti avec euh, Bayal Bayal Delona Balbi bal Djurko euh, Bouba ballon avec Bouba toujours avec Bouba Bouba Bouba Djurko Ahmed ballon avec Ahmed centre récupération du côté de Castor toujours avec Carlos ballon avec Carlos là-bas sort en touche en faveur de l'équipe de de Olympique de Missira ballon avec euh, misira. <laughs> benn Abdoulaye Thiaw nee na li am Castor amul fenn ci Rufisque comme ni nga ko waxee rek dafay dëggal sa wax ak ran mm, waaw benn Abdoulaye ñu ngi koy ñu ngi koy ziar bu baax benn moom it ndaanaan la woon uh-huh. ndaanaan la woon c'est defe naa c'est le jeune frère à c'est avec Castor toujours, avec ah, Carlos. Carlos aussi, il C'est fait le centre, récupération du côté de Castor, toujours avec Bayal. Euh, son gardien, Elage. Euh, ballon avec Elage. Elage euh, qui donne la balle à Ahmed Diop. Hassan Ndiaye, excusez-moi, man maa nan Ahmed rek Hassan la. C'est Hassan Ndiaye. Récupération de balle sur cette touche avec l'équipe d'Olympique, avec Babacar. Ah, olympique aussi, il faut Ballon avec attention, avec le numéro 11. Ah oui, il faut que nous. Tcherno. Et l'arbitre siffle une faute ah, ah, qui aussi? de l'équipe olympique. Olympique aussi. Il faut que nous, nous, nous, nous, dañu suufe woon té bu ñu suufee du ñu mhm. donc à da de di outil étouffé mhm. obligé li ñu rester derrière mhm. ñu jouer ci sen zone té lolu wouru donc olympique bu bëggé ñëwaat ci match il faut mu yëgal blogam comme ni, ba paré aussi jël initiative jël responsabilité bu yoré bal bi jëm ko euh, confisqué euh, privé ko Castor aussi sonal leen tuuti parce que ñom dañuy top si ballon bi di daw rek c'est reparti ballon avec Carlos passe, Charlemagne attention cette balle récupération du côté de l'Olympique et l'arbitre siffle une touche en faveur de l'Olympique toujours avec Olympique avec son numéro 11 jox le numéro 6 Alioune Alioune défend la passe attention à cette balle attention et l'arbitre dit qu'il n'y a rien arbitre et ah, Carlos repousse la balle attention avec ce contre-attaque toujours avec Masser récupération du côté de l'Olympique avec son gardien de but euh, avec le gardien. Il fait la passe. Attention à cette balle. Attention à la défense de l'équipe olympique. C'est maintenant avec le numéro 7, Babacar. Il perd la balle et ça sort en touche. tout cas, nous avons le feu. De l'équipe olympique. de l'équipe de olympique de Tira. dafa mel le lu xew mais euh, Ben Ben Ben bi ngay wax rakku rakku le wala bokk mom la Ben boss ben Abdoulaye. dafa melni waaw am na parce que euh, rak boo soo am na benn benn euh, benn rak benn rakam boo xam ne benn la tudd benn benn en tout cas benn lañ koy woowee moom it euh, il fait un excellent militaire. Mhm. Mhm. am na rakam bu tudd noonu que xam nga boos famille football la aussi famille parce que papam doyen Thiaw nekkoon na suñu président saltigué

Ah, attention à cette balle. Non, non, non. Attention, récupération du côté de Cassor avec Charlemagne, euh, toujours avec Alune. Et la balle. c'est une action de euh, euh, olympique. C'est action bi Charlemagne uh-huh, uh-huh. Oh, expérience. Un grand joueur position donc pour remettre son, pour mettre à son, ah oui, il a l'expérience. Récupération avec Bayal, attention, ballon repoussé avec Bayal Malou. ñu avons xëccoo bal au niveau du rond central waaye dafa euh, olympique récupérer la balle toujours avec olympique ah il fait la passe au niveau de l'entrejeu récupération bien avec Zouma et l'arbitre siffle une faute c'était bien joué de la part de cette équipe c'est joué vite c'est joué vite balle. attention euh, Toujours avec le numéro 17. 7. Attention à cette balle. Attention. Et rien. Et la balle sort en faveur de l'équipe de Castor avec euh, Payal. Euh, balle begin, c'est maintenant en faveur de l'équipe euh, de Castor. Mais c'était quand même bien joué de la part de cette équipe de, ah, bah, Olympique. Bah, de pousser. attention et l'arbitre siffle une faute il siffle une faute. Une faute l'arbitre siffle. Ah, euh, en faveur de l'équipe euh, de, Olympique sur euh, le numéro 17. Ah il faut que Olympique il faut que nous ce match Il faut que nous ñëw ce match le plus rapidement possible. C'est le numéro 7 bah. qui va jouer la touche. L'équipe de Olympique la, parce que touche le soufflet. Et c'est parti. Euh, Djornoko. Attention à cette balle. Et l'arbitre siffle une faute. Euh, l'arbitre siffle une faute en faveur de ah, l'équipe. Ah, c'est léger hein, pour siffler les fautes quand même, Seynabou. C'est léger pour siffler, euh, pour siffler les fautes de la part euh, de l'arbitre central. Mm -hmm. est-ce que olympique Fatou Sow Fatou Sow tudd maa leen di tudd sank ba léegi. Fatou Sow ban la naa fi daaw da bàyyi daaw da depuis ASEC Ndargu Ndaw. tudd naa fi junior bi nekkoon équipe bu ASEC ndar gu ndaw nee naan ma tudd leen ak équipe bu ASEC. kan si équipe bu mag bi asek, ndar gu kan ndaw kan moo wax loolu. Euh, c' est Fat Farou Farou Farouma Sow. ah Farouma Sow. nee na naa tudd ASEC. waaw équipe bu mag la moom mag la. waaw waaw waaw mën naa ne depuis 2019. waaw ah, yaa gëj na fi wax nga dëgg wax nga dëgg. Euh, li def nii euh, gëj na fee am. wax nga dëgg depuis 2017 2019 asek mi ngi ci yoon bi. non xam nga ASEC zonal. Mhm. départemental. Mhm. régional. dem phase nationale ñëwaat ren mu ngi ci parcours zonal mu ngi dem mu ngi quart de finale départemental mu ngi quart de finale régional di di di ko waaj si trois tableaux yëpp loolu kay kenn kenn dootul est-ce que jar naa wax kenn naa

Carlos. Il fait la passe. Djornoko Zuma, toujours avec Zuma. Quel joueur euh, Merci oh, il Zuma. Est magnifique. Attention avec Super. Masser. Ballon avec Masser. Faille. Récupération ah, du côté il fallait, jouer à une deux. il fallait jouer à une Du côté d'Olympique euh, avec le numéro 17. Le numéro 17, Mbach. Ibrahima, toujours avec Ibrahima. Il fait la passe. Djornoko, son numéro 11. Et la balle a été repoussée euh, par la défense de l'équipe de Castor. C'était bien joué. Euh, c'était bien défendu. Euh, touche bien à Castor. Oui, c'était bien défendu de la part du défenseur central de Castor, le numéro 6. Il est costaud. C'est Hassan Diaye. Ah oui, il est solide la défense de Castor. ballon avec Carlos toujours. Un joueur très expérimenté du côté de Castor. Récupération avec Charlemagne. Ah, il a but. Attention à Charlemagne, la balle est trop longue. Il faut, il faut, il faut, ah, donc. Euh, en tout cas y différence face à ses adversaires c'est rek moi, précision. ci qui, ci de vérité mhm. voilà de la part euh, de l'expérimenté joueur attaquant qui est Charlemagne qui est en train vraiment de faire la différence à chaque fois face à ses adversaires il y a a lucidité concentration et précision. à qui dernière Kirby de la part euh, de Charlemagne. Sinon, dans l'ensemble, il est en train vraiment de faire une excellente partie à Sénébou c'est la récupération avec Zouma Zouma jël na bal bi jox na Bayal Bayal def un centre ouais dafa mel euh, bal bi atterrir na ci loxo yi ñi nga ñoo di Olympique domicile euh, récupération avec euh, le numéro 17 toujours ballon repoussé par la défense de l'équipe de Castor récupération avec le numéro numéro 18 de l'équipe amul soutien amul soutien amul Ben soutien amul Ben soutien de la part de ah, ah oui Djibril Djibril amul Ben soutien de la part de ses partenaires il faut que nous nous soutenir attention avec Olympique euh, il fait la passe dire son gardien attention cette balle attention à la défense de l'équipe olympique. et son gardien de but aussi à Sénébou il n'est pas dans le match il n'est pas dans le match le gardien de but euh, de de Olympique de de Missira il n'est pas. et ça peut être euh, vraiment dangereux pour l'équipe de dans l'Olympique de Missira, il faut qu'il reste concentré et serré derrière à Sénébou. merci c'est euh, euh, nous suivre tamit Nous sommes di euh, ah, coach voilà qui président grand coach ah oui Tafa balle sort touche aussi le président Mbaye Fama aussi docteur président là, entraîneur là, dirigeant le joueur là, moom lépp la ah, ci ah, ci ci jaloore man naa ne Modou Modou mooy mooy jaloore parce que mon léppam jaloore la ah Modou Amar ah, président aussi Diego Ndoye aussi ñu ngi koy nuyu nga xam ne moom it ren dafa ñëw ci équipe bi ak Dolé, di si jàpp bu baax a baax a baax a baax di nuyu mais di nuyu aussi ak ki nga quand même euh, un supporter exemplaire du côté de Dialoré, Mouy Bangoura vraiment supporteru Tëngéej FC mais nekk supporteru Jalooré boo xam ne supporter bu ràññeeku la. Jalooré jaral na lu nekk moom Bangoura. donc euh, vraiment ñu koy nuyu aussi di rafetlu taxawaay bi mu am. ci ci Jalooré non non ko xam. vraiment vraiment il est yi nga xam ne il est euh, yore. waaw la ñu koy bëggee bu baax. voilà c'est ça mu c'est reparti avec Olympique. Ballon avec Olympique, euh, centre. Attention à cette balle. Toujours avec le numéro 17. Récupération du côté de Castor et l'arbitre siffle une faute en Olympique de Missira. Euh, faute pour Olympique de Missira. Olympique euh, sur le numéro 17. le numéro 2 C'est un taxaw seen taxawaay seen bu dafa mhm. match bi des na façon bi ñuy joué dafa solidarité bi amul ci mobilité bi solidarité bi engagement bi aussi bi war ci match bu bu capital bu mel nii tamit des na du côté de olympique à attention à cette balle avec Charlemagne attention à, attention à cette balle. récupération euh, du côté de olympique avec son numéro 15 euh, Saliou. bien joué. Saliou il fait la passe. bien joué bien joué bien joué. et l'arbitre siffle en jeu. ah oui. L'arbitre siffle, euh, euh, signale mais, hein, mais, mais, c'est mais c'est debout, c'était bien joué dans l'ensemble. C'était bien pensé, mhm. c'était bien construit. Uh-huh. Et bien joué dans l'ensemble de la part de cette équipe de, de olympique de, de Missira. dit avec ce numéro Ni il est ah rapide. Ah oui, il faut que. attention. Non, je ne surprendre la défense adverse parce que c'est un, un, attaquant qui est percutant, qui est très rapide. Voilà. Mais ses partenaires, fin qu'il passe, moi aussi, intervalle. On ah, a koy passé intervalle bi bu ko defee mu mën contourner à défense euh, voilà tout à l'heure te bu ko échappé rek mën na def différence. ballon échappé mën na def différence. jox na euh, Bouba bi euh, Bouba fait le centre attention avec Farah récupération du côté de Olympique. récupération de balle du côté de Olympique de Missira avec Olympique ñu ngay xëccoo ñu ngay joxante bal bi au niveau du rond central. Attention, récupération du côté de Castor. Euh, toujours avec Olympique, récupérer nañ bal bi arbitre bi Castor récupérer nañ avec euh, Zuma maintenant. encore Zouma et la passe jox au niveau de l'entrejeu. jeu oh, il est excellent toujours avec Bayal Bayal def la passe. Euh, il a surpris il a surpris il a surpris le numéro 15 de l'équipe. Charles il a été surpris attention ça peut être dangereux. attention récupération et ça passe à côté euh, du euh, deuxième poteau. Attention à l'équipe de Castor, c'est debout. Mhm. Attention à cette équipe de Castor qui est en train de dominer. bien occasion te mhm. est-ce que vous pouvez regretter. surtout est-ce que vous qu'un que de match bi faut basculer alors que Olympique de Missirah a ñëwaat à match pourquoi pas égaliser et pourquoi pas remonter équipe bu à Kassor et pourquoi pas gagner à Kassor est-ce que a nekk regret pour cette équipe de Kassor alors que Kassor m'a dominé à six possessions dominé à peu maîtrise dans le jeu m'a dominé si phase à construction m'a pas eu occasion de but dugal na si de but te waroon na le maximum de buts possible moo gën a wóor match bon nekkee si temps fort dominer équipe largement day occasion da nga war a le maximum de buts possible Seynabou moo gën a wóor parce que match fait basculer te ni muy basculer dafa gaaw Seynabou Diouf euh, Accra comme ni nga ko waxee euh, match dafay basculer te actuellement ñu ngi seen temps fort euh, te équipe bu Missirah aussi encaissé nañ mais bàyyiwuñu. non non bàyyiwuñu non ñu ngi ñëw ndànk-ndànk ñoom ñoom ñu ngi ñëwaat sax ndànk-ndànk. essayer de gagner du terrain nag ñi erreur ci seen ginnaaw dafa bari. waaw erreur défensive seen position défensive baaxul. erreur yi dafa bari trop trop trop si ñoom. attention avec li ñuy perte ba aussi dafa bari. Djibril il fait la passe attention à attention à cette balle avec euh, l'équipe olympique. le numéro 6. Le numéro 6, Aliou. Aliou fait le centre. Attention, euh, ballon repoussé euh, par Bouba. Bouba repousse la balle. C'est la fin de la première période de cette rencontre entre l'équipe de Misira et l'équipe olympique de, Castor. Et Castor 1, Olympique 0 à Effectivement, c'est un match plaisant, un match très rythmé un match euh, très technique et euh, très riche euh, de la part de cette équipe de, Castor. Vraiment, nous produire un jeu pour Amsolo, à mot dominé à qui possession, mot pour maîtrise dans le jeu, mot pour phase la construction moo ëpp ay décalage à yu Nous def ñoo ëpp ay ni ñu ni ni à ballon bi ci première zone moo gën propre bu au niveau de l'entrejeu ñu ressortir ko à proprement en forme de triangle il se retrouve tranquillement à les trois milieux orienté jeu tantôt à gauche tantôt à droite pour retrouver à les attaquants à deux côtés à l'attaquant axial aussi ah, mais malheureusement pour Castor ben lañ alors que nous dominé largement à première période face à Olympique à Damisira alors que nous nañu à ah, cartonné ah, un maximum de buts possibles. malheureusement pour nous defuñu est-ce qu'en deuxième période bu Olympique ñëwee du amaat du Olympique bu première période attendons de voir mais en tout cas à Castor il a fait euh, euh, un, premier mi-temps vraiment euh, plein plein plein plein parce que à réussir ne lepp moko réussir lepp moko dominer dominé ba mu sëf benn bi rek la dugal mënoon na cartonné ki nga xamné moy olympique abou bu Missirah ci première période bi mais en deuxième période bu ñu est ce que olympique bu Missirah dina indi benen visage bu wuute ak bi mu indi bi mu bi mu indi bi mu indi ci première période bi parce que olympique de Missirah ci première période bi amul won répondant à précision amul won ci seen i passe à, à balle de combat yi dañ ko doon ñak deuxième ballon yi dañ ko doon ñak présence bi ci milieu terrain bi dafa desoon de la part de cette équipe de olympique de Missirah devant ay appel en profondeur à percussion à attaque bi défense bi aussi ils n'étaient pas solides défensivement concentration au niveau de la défense le gardien de but aussi amul concentration début de partie bi donc en deuxième période vous avez vestiaire xëy olympique dinañu rectifier que nous bëgg nañu ci deuxième tour yi parce que bu ñu voulons gagner ci deuxième tour yi foog ñu gagné match bi face à Kassor te bu ñu bëggee gagné match bi face à Castor war nañu beneen visage bi ñu en première Sénégal. Merci à Ndiaye euh, pour euh, cette euh, belle analyse sur cette rencontre qui oppose l'équipe de domicile. spectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan Mali Seye depuis Colobane di nuyu waa di leen wax ne axlul café gi ah, ah, axlul café gi mais axlul café gi ñu ngi lay xaar en tout cas ah, bu café gi bu café ñëwul bu ñu waxal dara waa Colobane daal ñu ngi koy xaar waa Galaxy ñu ñu ngi leen di nuyu bu moo jiite kan moo ko jiite euh, ñoom nag moom axlul café gi ko jiite ñoom mooy jëwriñ bi waaw waaw ñu ngi leen ñu ngi leen di nuyu waa ahlul café ñu ngi leen di bëggee bu baax voilà xamante ne ñu ngi leen di bëggee ñu ngi leen di bëggee bu baax di leen di kontaan ci ñoom Euh, des statistiques statistique euh, de cette rencontre. Mhm. Euh, pour la sur la première période. Mhm. donc nombre de tirs Castor 9 Olympique 3 tir 4 et Castor 3 Olympique 0 corner Castor 2 Olympique 0 hors Olympique 3 Castor 1 faute Castor 12 Olympique 8 carton jaune 0 partout carton rouge 0 partout L'Olympique statistique de la première période de cette rencontre Euh, so euh, euh, avant ñi avant ngay delloo ñu nuyu président Ousmane Ba nga xam ne suñu suñu partenaire la suñu xarit la moom dafa fas yéene ànd ak ñun suba ci demi-finale yi ci ak Makhtar Diallo Ah, nga xamné moy ah, moy PDG Sangomar ñoom moom rek parce que dañuy wo ñëpp ah. non non non dañuy wo ñëpp non dinañ am ñëpp mais ñoom nga xamné ne dañoo dem demi-finale ñu ngi leen di pour euh, la couverture euh, des rencontres non couverture bi euh, des demi-finales non xam nga xam nga dañu am donc mën ngeen ñu contacter ci numéro bi nga xamné dina afficher après après dinañ ko rappeler ngeen contacter contacter yu fofu pour la couverture de vos de wa mais xam nga comme ñom ñewu mhm. te ñi ñew nañu mhm. ba confirmer ne inchallah suba dinañ tàmbali. mooy muy euh, Ousmane Ba vice président da premier vice président bu bu bu ASC Castor. Ah, ti te moom a Baba Babat ba a bâtiment ak euh, xaritam maxtar Diallo nga xam ne mooy euh, PDG Sangomar ñoom dañu bëgg tàmbali dès demain incha allah pour pour jël demi-finale yëpp vingt demi-finale yëpp lañ bëgg a jël ñoom léegi nag. Euh, keneen koo xam ne aussi euh, sa équipe a ngi joué te nga bëgg a euh, ànd ci accompagner ci télé parce que télévision aussi foog mu am ay partenaires yu bëree bëri à seen pour mën a dem. te la télé bi toll donc ñu ngi xaar partenaire yëpp mais en tout cas Ousmane Ba ak Mactar Diallo ñu ngi ñu ngi ñu ngi bëgg ñu ngi leen di bëgg seen partenariat bobu ñu fas yéene ànd ak ñun. suba inshallah ci demi finale. di nuyu mam Dické Gadio euh, depuis Castor euh, la petite sœur à Babi Gadio le président de l'ASC à Castor. mam nga sama sama chérie la. parce que sama sama cousine soxna la. Mhm. donc mam Dické sama chérie la ma koy bëggee bu baax di content ci mom diko nuyu. parce que euh, mom sama lepp la sama chérie koko la ndax sama sama sœur jabar la. Mame Dike Gadio président Babi Gadio aussi ñu koy parce que le président xam Babi président Kassor. Mhm. Ousmane moi premier vice président. Mhm. mais Babi moi président Kassor, euh, donc ñu nuyu waa Kassor. yëpp di nuyu Babi aussi euh, Libas Libastal xam nga Libaas ancien ancien joueur Castor la. donc ñu koy ñu nuyu grand libas vraiment très élégant très technique ba léegi noonu la daanee noonu la nekkee ndaanaan. ba léegi ñeme naa jël Libaas dugal ko ci parce que ndaanaanu football la boo xam technique bi am ci mom, xam-xam bi élégance bi ak intelligence bi Libaas am boo ko muy football ba fimu mu ne ba fimu tollu ni, ci âge bi mo am daf lay jaxal loolu mo lay wan ne talent vraiment amul amul prix talent dal mom mom mom mom rek mo meuna mën a fay. Euh, merci beaucoup euh, merci Malik Ba merci Ibrahim, Sissé, euh, merci Cher Sey, merci à tous nos téléspectateurs Nous sommes à travers la galaxie TV Sénégal la régie à vous l'antenne Et c'est reparti ici au stade Ngalandou Diouf euh, sur euh, la deuxième période de cette rencontre entre l'équipe de Castor et l'équipe de de Misera. Euh, toujours un but à zéro l'équipe de Castor. est reparti avec Olympique Djibril. Ballon avec Djibril. Passe. son numéro 7. la balle a été repoussée par la défense de l'équipe de Castor. Récupération avec Zouma. Zouma Moudjorko Bayal ballon avec Bayal et Balbi bal euh, la passe mu jox pas récupération avec Baylay et l'arbitre une faute en faveur de l'équipe de Castor sur Masser Faye faute sur Massayer Faye c'est reparti et la balle sort en touche en faveur de l'équipe de Castor qui va être jouée par Carlos jox ko Samba Aliou Samba à euh, euh, bal récupération euh, du côté de Olympique ballon avec Olympique ballon avec Olympique et la balle a été repoussée par Charlemagne et ça sort en, en touche en faveur de l'équipe de Olympique ballon avec Olympique et c'est joué euh, ballon repoussé euh, ñu Balbi Balbi, bi euh, c'est à maintenant avec Bouba récupération avec Farah Carlos récupère la Balbi, bi Samba Alun Samba récupération du côté de l'Olympique avec son numéro 10 attention à cette balle avec Zouma ballon avec Zouma toujours ngay le centre attention à cette balle avec Farah belle sortie du gardien c'est directement entre les mains du gardien de l'équipe d'Olympique ah Seynabou est-ce que a blessure parce que dafa mel dafay sort mais ah, c'est Seynabou encore Zuma et toujours Zuma très bon milieu de terrain. attention avec le numéro 17. récupération avec l'équipe de Castor à Olympique récupéré nañ bal repoussé euh, par Hassan récupération avec Farah. Farah défend la passe jox Carlos. Ballon avec Carlos, il fait le centre. Attention à cette balle. Farah, il s'est blessé. Attention, Farah toujours qui tente de passer. Euh, récupération du côté de l'Olympique. Olympique récupère une balle, def la passe, sur son numéro 2. Le numéro 2 est l'âge. C'est Nebou, Farah, il n'est pas à 100%. Il s'est blessé. Peut-être qu'il s'est blessé parce que Mouye Mouye, sort. En tout mhm. cas, il n'est pas à 100%. Farah, tu es à 100%.

mu ngi laaj programme deme bi yaakaar naa Jorga Montagne mooy tase ak Castor Renaissance Mam Siré di tase ak euh, ASC Cité Gabon. Jorga Montagne ban ban Jorga Montagne ak ASC Colobane ñooy tase 16h. Ah, euh, Renaissance euh, Mam Siré. zone 1A di tase ki nga xam ne moo di ASC Cité Gabon à partir de 18h. zone 1A du président Babacar Ndiaye zone 1A du président Babacar Ndiaye. moom. loolu lañ am ci programme du bu. Euh, c'est la zone 1A e qui va jouer euh, le tableau euh, du demi-finale. Et c'est parti. C'est maintenant avec le gardien. Ballon avec le gardien. Récupération avec Masser. Ballon avec Masser. Il fait le centre. La balle a été contrée. Attention à cette balle. La tête de Aline Samba. Attention, ballon repoussé sur le poteau. La tête de Alun Samba est passée sur le poteau. Ah oui, c'était Toujours avec Alun. Ballon avec Alun, il fait la passe. Il n'a pas suivi. Il n'a pas suivi. Farah, il n'a pas suivi parce que à ah, Farah du ñëw du appel du du Charles parce que Charles dafa def côté bi appel euh, kon waru ko fa fek dafa a dafa dem wara dem en position d'action. Mhm. récupération du côté de l'Olympique. Ballon repoussé euh, par Hassan. Ballon avec Hassan. Mais, euh, mais c'est le gardien de but de, l'Olympique. Vraiment, il Cool, hein gardien de but bi xawma lu ko dal waaye moom nekkul ci match avec Zuma Zuma jox na euh, ki nga xam euh, modi euh, Bayal. Bayal bien joué bien joué bien joué bien joué Charlemagne toujours avec Charlemagne et la balle sort en corner mais dafa mel arbitre bi lu mu wax dafa mel ni ñële la jox ñele la jox possession de balle l'équipe de l'Olympique waaw ah, arbitre bi daf ne xalaat ne dafa bal bi dafa laalaat Charlemagne avant muy génn. Mhm. mais direction bi bal bi jël. mënu mënu nekk mënu nekk si mètre ci tànku joueur bi direction bi bal bi jël. voilà mënu nekk si mettre xam nga. te bu fekkoon bu fekkoon Charles ko génn. waaw bu ko Charles génnoon direction bi day changé. mais que défenseur bi laal moo tax mu nekk euh, corner. alors repoussé par Hassan et ça sort en touche en faveur de l'équipe de euh, Olympique de Missirah. en tout gardien Antoine le gardien non non non nekku fi nekku fi nekku fi nekkul ci matcham am. son match nekkul ci matcham xawma nak lutax xawma nak lutax mais en tout cas nekkul ci nekkul ci match bi. Euh, donc euh, c'est reparti ballon en possession avec l'équipe de l'Olympique de Misira de Castor du moins avec Bouba Toujours avec Bouba, Djorno Balbi à Carlos. L'expérimenté latéral gauche. Avec Farah maintenant, euh, ballon avec Farah, récupération du Farah, il n'est pas à 100%. Il n'est pas à 100% dans ah son oui, deuxième il période. Pas à 100% euh, peut-être qu'il s'est blessé. Il s'est blessé. bu ñu euh, insister nag mooy ñu génne ko. bu ñu insister dina aggraver blessure bi ba dina porter préjudice équipe bu de bi parce que ça yi bu yoree bal bu il ko dañ koy jël parce que nekkul à 100% de ses moyens. C'est maintenant en possession avec l'équipe sur ce coup franc va être euh, par son numéro 2, Elage. Ballon avec Elage euh, djouf Centre. Attention à cette balle euh, directement entre les mains du gardien du Castor Ballon avec Elage qui fait la passe. Djornoko Zuma qui est en train de pousser. Attention avec Zuma qui est en train de pousser. Zuma, il fait la passe. Attention à cette balle. Attention avec Bailaï. Et la balle a été repoussée et c'est corner. C'est corner non non non, non c'est c'est sortie de but là. sortie de but c'était encore bien joué de la part de, de Zouma. très bon milieu de terrain. ballon repoussé euh, par Hassan et ça sort en touche en faveur de l'équipe de Olympique de Missira qui va être joué euh, par son numéro 7. Le numéro 7 qui va jouer la touche. Attention, récupération du côté de Castor avec Omar. Ballon avec Omar Carlos. Djornoko euh, Charlemagne avec Charlemagne il fait la passe avec Farah. ah oui Farah non non il est diminué Farah il est diminué. il est diminué il n'est pas à 100% à Farah. récupération du côté de Castor avec Alun Samba ballon avec Alun euh, jox Balbi euh, il est en train de pousser toujours Zuma. ballon avec Zuma. un excellent joueur à Sénégal oh il est énorme ce jeune homme. de Zuma, pas Ousmane récupération du côté de l'Olympique avec son numéro 15 Ou à ñu Balbi, euh, Mouifara euh, Zouma toujours récupère la balle jox Bouba Bouba euh, le gardien de but de l'équipe de Castor ballon avec Elage c'est l'homme du match de cette partie avec Elage. ah c'est Zouma le numéro 17 ah oui le milieu de terrain de Castor ah oui il est Zuma. il est exceptionnel non il est excellent génération foot récupération avec Bouba Bouba Djorko, Zuma, toujours avec Zuma. Regardez-moi ça garçon. ballon avec Hassan. Hassan Deloko, Zuma. Zouma quel joueur oh il est tranquille hein. bien joué Ça xam ça, attention avec Bayal il fait la passe bien joué euh, Massière récupération Bayal il fallait jouer en première intention c'est avec l'équipe olympique attention avec Olympique ça peut être dangereux. ça peut être dangereux pour l'équipe de Castor. Et la balle a été repoussée. Attention à cette balle, toujours avec Olympique. Et euh, ça sort. C'est maintenant en possession avec l'équipe de Castor. Attention à la défense de ah, l'équipe il faut de... que Il faut que Castor fasse attention, c'est parce que... Attention à l'équipe de Castor. Euh, qui ah, est en train de, ah, euh, oui il est en train de revenir dans cette rencontre, alors que euh, ben but d'écart Moam, Olympique de Missira à Castor, mais Olympique, il faut que Mou, il faut que Mou gagne. Gardien de but va être. Euh, va être oui, oui, il le faut. Non, non, Nekul, Nekul, c'est machine. Ibrahima Gueye va. Nekul, c'est machine. Ah, Ibrahima Ba, euh, le numéro. Le deuxième gardien de Messira. Euh, Mentalement, Nekul, on ne sait pas ce qui se passe. Mais. Euh, ah, il n'est pas... loolu itam day am nekkul ci jour am en bi mu jël c'est c'est erreur la def. non erreur la erreur la donc loolu. mën na ko topp waaw amul mental bu foor waaw. daf koy topp xam nga maa lay wax ne la bi loolu amee de la rencontre donc mooy ñu génnee ko. xam nga maa ngi lay wax ne bi loolu amee. il fallait que staff technique bi bande touche bi ses partenaires ñu jàppale ko. dañ xam dara day am. voilà voilà. Mhm. waaw waaye mënul nekk. kon dafa wàññeeku. qui est qui est fort. waaw loolu daf ko wàññi quoi mm, nekkul à 100 parce que le but euh, c'est de la si erreur am la jógee ba bii bi dugg. léegi équipe bu Castor bi aussi euh, li ñuy am di ko puis muy kam dugal ko maanaam kam dugal ko te bu olympique dugalee rek non non non confiance bi mooy changer de camp sax fi mu ne olympique bu égaliser woon rek moom mooy am confiance bu boobaa bu boobaa Castor mooy dute. Castor aussi xaw nañ wàññi dafa nekkoon à 100 pour cent mais fi mu ne tout à 100 pour cent donc mu ngi soox xaw ma nag lu tax am na daal lu wàññeeku ci moom en tout cas bu fekkente ne dafa am blessure. Euh, voilà sinon day continuer di jouer day aggraver blessure non non fara sax Castor da la mhm. pour suite compétition bi donc ku mel noonu jour bu am importance boobu boo ko amee da nga koy noppal voilà da nga koy bàyyi mu noppalu reposer blessure bi pour que bu Castor Missira, adjoint entraîneur bi euh, vient d'avoir un carton adjoint entraîneur bu olympique euh, carton lan la ko jox ah, carton rouge bu ko joxee rek dafay jóge ci banc bi. voilà war a jóge ci banc de touche. carton rouge et il y a euh, il y a deux changements qui se préparent. Mhm. c'est Souleymane qui va faire son entrée. Souleymane dafay dafay dugg à la place de. Fara voilà. Souleyman prépare son entrée. Le numéro 11 de l'équipe de Castor. Merci à Alpha 6 qui nous suit euh, depuis, euh, depuis chez lui. Akran, Alpha 6 n'est pas nous ziar, nous suivre. Euh, depuis chez lui. Sunu maître, sunu maître. Notre mentor. Sunu maître, wow. suñu mentor bi serigne bi serigne bi. serigne bi <laughs> nu ngi ziar bu baax serigne bi talibé yaa lay ziar bu baax. Alpha 6 qui ne ménage aucun effort à ah, servir sa population taalibe yaa ngi seetaan euh, donc moom euh, espoir, rek lay dund moom rek lay top. di bégal ñëpp gis nga fara xëy na li ñu gis la la bi gis ah même bu dee bëggul génne moom même bu dee fara bëggul génne. donc il y a deux changements qui se ah, préparent euh, à Cran. waaw du côté de Castor il y a Serigne Deme et Souleymane. waaw ñaari attaquant lay dugg bàyyi laay moo bàyyi laay voilà. ñaari attaquant yi lay génne quoi. Mhm. fara la génne comme milieu milieu offensif ak Baye comme attaquant. Mhm. donc faut dugal beneen attaquant dugal beneen militaire terrain apporter fraîcheur au niveau de l'entrejeu parce que militaire terrain où donc c'est Serigne Dem euh, moo voilà c'est le fils à Libas. à ah, Libas. c'est le fils à Libas. Libas Tal. Libas Tal. ah bon oui. c'est le fils ah, à Libas mooy Libas. Libas là. mais est-ce que est-ce que Serigne mel est Libas. ah il est bien. Hein? ah est bien. ma est ko. xaaral ma xool ko en tout cas am na papa football kat am na ay yoo xam ne ay ndaanaan lañu parce que xam nga famille Tall ñoom ñëpp ay football kat lañu. Mhm. ay ndaanaan yu ay ndaanaan dafa nekk ay ndaanaan dafa nekk Cheikh Tall boo ko waxee <laughs> da nga da nga naan da naan jéexal na téere football. Mhm. nga boo waxee Libaas Tall da nga naan. Ah, ah, téere football yi jéexal nañu ko parce que aussi sama rakk la. ah Serigne. sama rakk la sport si deret ji la. ah macha allah waa seen <laughs> seen deret la waaw seen deret la. macha allah. yàlla leen yàlla cat xale yi. Hmm? Euh, donc, euh, c'est reparti euh, du côté de Castor avec Zuma, toujours avec Zuma qui fait la ah oui. Carlos. Bien joué. allons avec Carlos, Moudjurko Charlemagne. Charlemagne. fait le centre. Attention à cette balle, ballon repoussé euh, par la défense de l'équipe de euh, de Récupération du côté de l'Olympique. Euh, Bayal récupère la balle, mais la famille ñak nako mu koy récupère la balle. Bayal récupère la balle, jox Kozuma il fait le centre et la balle l'arbitre revient sur la faute. Ah, Bayon avantage mais il faut revenir sur la faute sur l'attaquant de le Nouveau, ah, le nouveau attaquant. Euh, Suleiman xam nga Souleyman mën nga ah c'est deux c'est deux frères hein, donc deux frères qui nekk un militaire qui nekk un attaquant ah oui donc Souleyman mën na indi euh, mën na mën apporter un plus ah oui avec vitesse dans cette équipe attention à ah, cette balle pas efficacité avec Serigne la tête récupération du côté de l'Olympique mu wér Diobal bi ak Massière la c'est une faute ballon bi lu muy remise c'est euh, le ballon bi waaw ah, Serigne mënoon na ko dugal peut-être dafa jugé ne mu jox ko Massière non remise le bougon, quoi mais moom moom il était bien placé Serigne. pour le la balle. bien placé. le fils de Libasta euh, ancien à, euh, à, euh, joueur de Castor, Castor, un joueur très talentueux, très technique, très élégant, très intelligent Libas. Ba légui mo dakh football xalé yi. Libas Tal. Ba légui mo dakh football xalé yi. centre. Attention à cette balle. Récupération du côté de Olympique récupéré euh, pousse il fait le centre directement entre les mains de l'âge le gardien de l'équipe de Castor euh, ce Elage euh, Defne la passe à Bouba ballon avec Bouba Bouba il fait la passe au niveau des intervalles Carlos attention c'était bien joué de la part de Alun Samba. Mmh, mmh, mmh. ah oui revenir une faute. Euh, hors je le sifflet euh, sur. Euh, alors que la waroon récupération côté de l'Olympique l'arbitre siffle une faute pour Olympique de faute sur de l'équipe de l'Olympique. Toujours avec Olympique, avec son numéro 13, Mamadou, Balbi, à la passe. Son numéro 15, Saliou, Moudel Mamadou. Attention, ballon avec Mamadou delloo Balbi, bal bi eh, ci eh, eh, Moussa Moussa def la passe au niveau de l'entrejeu récupération du côté de Castor avec Zuma. attention à cette balle jox attention attention à cette balle avec Khalifa ballon avec Khalifa toujours avec Khalifa qui tente de passer ballon avec Khalifa dafa melni attention récupération du côté de l'Olympique. Olympique récupéré c'était bien joué de la part de la défense de l'équipe d'Olympique. C'était pas bien joué de la part de Khalifa. Khalifa. Il fallait jouer à, à, à, jouer simple. Mhm. Attention à cette balle. Attention à cette balle. Bouba, toujours avec Bouba. balle avec Carlos. Ballon avec Carlos. Il fait la passe. Djornoko Zuma. Ah oui, l'homme du match. Ballon avec Zuma. Djornoko, Alun Samba. Il faut être Bien comme Un jeu Attention avec Carlos qui tente de passer. Il fait, il fait le centre. Récupération. très bon pied Récupération du côté de l'Olympique. Attention avec Djibril récupération du côté de Castor avec Alun Samba jox Balbi, bal bi ak nga xamné modi euh, Bayal Malou euh, ballon avec Bayal mu ngi kum kay jox mu dello ko Alun Alun Samba joxaat naka Bayal Bayo dello bal Bayal dello bal bi ci ginnaw dafa mel ni est par terre. waaw loolu euh, du de Olympique de Misira, Djibril il s'est blessé dafa am contact. loolu tax l'arbitre central effectivement l'arbitre central a arrêté. le match. match bi pour nous parce que aussi euh, Seynabou marché bi lu mu am euh, lu mu am euh, am solo lu mu neex neex lu lu ambiance bi neex neex lu mu am am spectacle am jeu ak yoyu am naa yaakaar ne wér-gu-yaramu ñoo bu solo mo moo ëpp solo motax yu mel nii bu amé donc da fay baax arbitre bi arrêté ko donc ñu wo ñi nga xamné ñom ñoom ñoo fi nekk muy wa croix rouge muy chapeur pompier ak corps médical bi fi ne ñu dem xol xalé yi parce que am naa yaakaar ne wér-gu-yaramu xale yi moo ëpp solo Seynabou waaw dafa mel ni euh, euh, jóg na Djibril s'est levé sànq dafa am contact mooy euh, compte kii bi muy xëccoo bal bi ici mhm. dafa am contact ak le joueur c'est looloo tax mu am blessure mhm. Djibril il est toujours un grand joueur parce que match bi passé moo tëye woon équipe olympique bi. non xam nga depuis ah, la première non Djibril taxawaayam baax na. Mhm. c'est un milieu de terrain am na taxawaay am na technique il est très bon mais dafa dajé ak euh, dafa am adversaire bu mu dajal. Mm-hmm. bo xamné xeyna euh, organisation moo organisation muy kassor mm-hmm. ñoo mobilité ëpp ay joueurs yu am expérience. Mm-hmm. mais mom ses partenaires dañ ko dañ leen fekk dañ ko fekk séwul manam solidarité bi wara am ci équipe olympique mo ci amul. individuel voilà solidarité bi amul si engagement bu bari bi bi war ci olympique pour mu gagner match bi aussi amul du côté de olympique. Ah, amul. attention avec Bouba. Bouba ballon avec Bouba delona Balbi, à attention cette balle avec Hassan ballon avec Hassan, Bouba. Bouba fait le centre. attention avec Charlemagne. ballon avec Charlemagne. récupération du côté olympique. récupération et l'arbitre siffle une faute en faveur de l'équipe d'Olympique de Missira sur son numéro 15. Saliou. Ballon avec Saliou. Saliou qui tente de pousser et la balle sort en touche La femme arbitre euh, une faute en faveur de l'équipe olympique sur Saliou et c'est reparti avec Mamadou Mamadou jox une balle à Gara Gara a la passe jox son numéro 17 Ibrahima attention au centre attention à cette balle Attention à cette balle. déclencher un tir Là, moi, je joue en première intention l'attaquant de euh, Attention à cette balle. Attention avec Massière, Massière, Massière, avec le gardien de l'équipe d'olympique de Misira. Euh, gardien on a fait attention. Ah, ah, ah, c'était trop risqué. C'était trop risqué. Il a réussi. Trop Mais c'était risqué. Ah oui, c'était risqué. cette équipe d'Olympique de Messira. Euh, c'est reparti avec l'équipe de Cassor, avec Masser Faye. Ballon avec Masser. Nyak euh, Nabalbi dafa mel ni ñàkk na bal bi ñàkk na ko c'est maintenant avec le capitaine de l'équipe olympique et euh, la ah, dafa war a defaru xam nga Massaer l'arbitre siffle une faute de l'équipe olympique de Missirah li tax li tax Massaer ñàkk defaruwul mhm. c'est-à-dire avant bal bi ñëw si moom da ngay defar sa position mhm. da ngay defar sa positionnement yow yow attaquant boo defaroo buñ la passé bal bi rek doo am problème mu dem ak moom mais boo defarul ñu passe la ngay doog a commencé defaru bal bi day réer ci say tànk c'est reparti avec Olympique de Missirah attention cette balle avec le numéro 6 de Olympique qui tente de passer. Attention avec le numéro 17. Ballon repoussé, toujours avec Olympique qui tente de passer. Récupération du côté de Olympique. toujours. Ah, sont en train de Attention. Bien joué et ça sort. C'est l'homme le plus dangereux de cette équipe. Le numéro 17. Ah oui, c'est le joueur euh, le, le plus 17. actif, le joueur le plus dangereux de cette équipe. De... Euh, Misira. Ah oui, Mougué pousse, mais ses partenaires. Euh, Tierno Ambach. dañu ko qui sewul ses partenaires ñëwuñu à sa niveau ñëwuñu ci niveau dañ ko comprendre voilà li muy li muy xëcc li muy pousse li mu bëgg ci match bi ses partenaires ñëwuñu fekk jeu bi dafa de faire, de faire, de faire, de faire dafa des De faire des ku nekk da ngay dem ak sa bopp voilà c'est ça organisation daal amul en tout cas du côté de Missira jeu collectif moo leen arrangé actuellement. Mhm. parce que bu ñu demee ci jeu jeu individuel rek du ñu am dara. fatigué. Mhm. Kassor aussi ñu ngi ñu ngi Olympique est en train de pousser ah, attention cette balle ballon repoussé par la défense de l'équipe de Castor. bien sûr. attention euh, dafa mel ni euh, tëdd na euh, Assane il s'est blessé. attention contre il peut faire la différence. Souleymane Souleymane attention but ah, Charlemagne. ah non, il a de l'expérience. de Charlemagne. À ah, quel but de Charlemagne à, euh, sur, le centre de Souleymane. Et pourtant, c'était. Et pourtant, c'était. Euh, Souleymane a le fait gardien, la différence. Pourtant, le gardien avait sorti le, ballon. Le gardien de but a repoussé. Mais il est en face d'un joueur très expérimenté. Très expérimenté, c'est Renard de surface. qui a profité de cette occasion pour marquer le deuxième but euh, de l'équipe de Castor. C'est un vieux Renard de surface, Sénébou. Et actuellement, Castor de euh, Olympique 0. C'est un, un vieux vieux renard des surfaces c'est un vieux renard des surfaces euh, c'est Diable de Charlemagne Chéri Fandaw borom ceeb yu <laughs> depuis Castor aay depuis Castor De nuit aussi sa maman Anna. C'est ma bu xees respect. Anna ana yi bari nañ waaye respect, xees pecc bi la waaw ah, madame Issa ah chéri Issa ngi noonu chéri Issa donc euh, vraiment, il a marqué un. Ah, donc euh, voilà le deuxième. Il a marqué un très joli but. Euh, mais, très ah oui, mais sous le centre de Souleymane. Ah, Souleymane a fait la différence. Le remplaçant de. Souleymane a déposé son adversaire. Voilà. Il a déposé son adversaire pour uh-huh. redresser. De bailaï, excusez-moi, d'autant pour moi. Mon pour redresser un centre. Donc un bailaï sort, un autre bailaï qui rentre. qui ah, oui, il fait la différence. Il Fait la différence. mais sous, pourtant, ce centre. Et pourtant, le gardien de but a repoussé. Il a repoussé. Il a repoussé, il a fait l'effort. Mais malheureusement, parce mais que avait na joueur yoy tassel wala am équipe yoy tassel dañuy profiter duñu dem dañuy xaar. parce que dañuy tenter sen chance meun nañ am. occasion pour euh, pour pour ñëwaat. non Charlemagne li mu dugal. Mhm. xam nga bitu ko am expérience. Mhm. même difficilement le dugal ballon. difficilement. ni mu dugalee ballon yaakaaroon naa ne sax day non da koy loobe dafa loobe bal dafa loobe gul bi ba pare mu am mu ànd ak mhm. loolu moo lay wan ne expérience bi mu am vraiment mu ngi mu am na ku mu doon dool bu ko bu ko defee day jàll ci kaw mën na ko sax mbëkk si kaw mhm. nit ki jou kaw góol bi wala si kaw kaw défenseur bi mhm. mais dafa xoolal dafa loobe dafa loobe mbëkk mi dafa jóg ba pare travailler mbëkk bi pour mu am précision oui Ablaï, le gardien le euh, Sall dit que le gardien pouvait faire mieux c'est vrai. waaw ah, mais repoussé mais il a repoussé quand même. voilà il a repoussé. ballon repoussé euh, par la défense de l'équipe de Castor. et l'arbitre siffle une faute en faveur de l'équipe de Castor. nga si tu es en face c'est Assane mais si vous en face. depuis tout à l'heure pourtant il s'est blessé. depuis tout à l'heure Oui, oui, dina depuis tout à l'heure il s'est euh, blessé. effectivement le gardien de but. li mu waroon def def na ko parce que parce que bal biñ ko centré dafa xaw a sori mu dem rëpp mu dal dafa tàllal dafa tàlli ba jeex repousser balon bi ba pare daf ko effet xoolal daf ko yëkkati dafa yëkkati balon bi pour pour joueur bañ ko laal mais malheureusement pour moom dafa am un joueur expérimenté bu ne si donc mu dugal bi boo xam ne wax dëgg yàlla biitu télé la bit la boo xam ne war nañ ko jàngale ci école de football pour les attaquants parce que li jafe ci dugal bi mooy attaquant li euh, euh, jafe si attaquant seen bi autant pour moi mooy dugal dugal bi mhm. Talla mooy wane na ne wane na xale yi ñuy uh-huh. vraiment mën na dugal am expérience et précision bi vraiment c'était c'était magnifique vraiment c'est un vieux renard de surface te wane waat na ko cet olympique euh, donc pour le moment mën nañ jàpp ne Castor est en tête euh, Castor est en tête avec 3 euh, points, avec 9 euh, points. ASEC Ndargundaou, pour le moment, son sort, est en deuxième position. Avec 6 avec avec, avec points. Olympique est en troisième position avec 3 points. Et Équipe nga xamné modi diamant, pour le moment mo jëlagum 4e avec 0 point. Donc non le classement pour l'instant. Pour l'instant. Attendons de voir la suite. Euh, parce que Olympique est en train de pousser à cran. Ah, parce que... Olympique est en train de pousser. Oh, effectivement. Et c'est parti. Et c'est parti. Euh, ballon avec Gibril. Djibril, il fait la passe. Attention, récupération du côté de Cassor avec Masser Faye. Ballon avec Masser, attention, il est en train de pousser. Euh, belle sortie de Charlemagne avec Charlemagne. Et l'arbitre signale un jeu de Charlemagne hors jeu la arbitre bi euh, assistant. waaw Massayer Massayer hésiter. dafa hésité. dafa hésité dafa yeex ci première intention bi lay paas Charlemagne bi muy def dédoublement bi rek avant mu koy romb la koy paas bu ko paasoon avant mu koy romb boobaa hors jeu du mën parce que moom Charlemagne moom moom mooy jiitu Charlemagne. mais dafa contre dafa yokkat ballon bi dolli beneen contrôle doog ko paas. donc fekk na Charlemagne nekk en Bien dit, merci bien dit ablay, d' accord nañ ak yow Ablaye Sall. Ablaye lu mu wax. nee sa sortie est approximative dès lors qu'il décide de sortir il doit à tout prix euh, si sam si xalaatam ah, dès lors que mu génn dafa assurer mais mais mais mais bal bu difficile la génne góol bi bal bu difficile parce que nekkul ci kaw ci souffle la ne ras de terre waaw ah, loolu moo tax difficile te da ko yokk ah def na effet ci bal bi de góol centre ballon repoussé mën a dugal rek ballon repoussé euh, par la défense de l'équipe de Castor avec Bouba euh, ballon toujours avec Olympique qui tente de pousser récupération toujours avec Olympique avec Djibril ballon avec Djibril son numéro 7 Babacar attention à cette balle et ça sort en touche en faveur de l'équipe de Olympique de Missira et c'est toujours avec Babacar qui va jouer la touche en faveur de son équipe Babacar le capitaine de l'équipe d'olympique Olympique Kassor prépare prépare un double remplacement c'est Malik euh, qui va faire euh, son entrée Malik de feuille d'ougou ki nga xam Hassan Sissé. Malik, Assane Cissé feuille d'ougou, dafay euh, de ak ki nga La modi Assane le défenseur de l'équipe de Castor ah, qui est, dans son match qui a fait un excellent match Est-ce que c'est le numéro 5 c'est le numéro 5. Moi, Bouba, moi, euh, c'est le, défenseur central de, défenseur, de En petite catégorie. Ah un, très, bon défenseur. Un très bon défenseur qui est en train vraiment de grandir. Mm-hmm. Il pousse petit à petit. Euh, vraiment, euh, c'est un, défenseur qui est intéressant, à Bouba.

ah kan aussi depuis. Mhm. Khalifa Ben Boss. ah Ben ah c'est le milieu terrain. Ah, ah, c'est l'ancien terrain ah, milieu terrain très technique. très puissant très technique très élégant Ben. sifflé euh, par l'arbitre central. nous, nous nous taraka ju baax la aussi benn. donc je disais que. mais famille kan famille kan. depuis depuis Kassor. ñoom Khalifa kan ñoom Khalifa kan. Mhm. ñoom Ahmed kan. Mhm. xam nga Khalifa euh, mom euh, moy moy moy secrétaire général goor ben jabar Ahmed Ahmed kan. Mhm. magu Khalifa mooy secrétaire général góoru benn jabar moo yor suñuy këyit moo yor këyit tay tay tay yow yaa ngi tooñ gaa yi rek moo yor këyit moo yor këyit Ahmed Kane ci jaaxal mooy yow yow yaay président bi xalifa moom ay waxam kenn waxu mais yow président bi ah, ah yaay président bi non non man xam nga man actionnaire laa non man actionnaire laa président bi alpha ay président bi alpha <laughs> alpha six mooy président <laughs> ah, donc euh, faute sifflée par l'arbitre central du côté euh, de Castor. Pablay Samb aussi ñu nuyu famille Samb Pablay. waaw Pape Samb xam nga ancien ancien attaquant et buteur bu Castor. Mm-hmm. Pablay Samb Pablay Samb ñu koy nuyu bu baax. nuyu suñu waa kër. waa di nuyu voilà di nuyu lay Samb bu baax a baax a baax. nuyu suñu waa kër man tamit. seen waa kër tamit. di leen jaajëfal ñu leen di nuyu di nuyu sa papa bi ñu góor gi ñu koy nuyu. mu ngi noonu. ah sunu di nuyu aussi mère di ko ñaanal yàlla aussi moom it yàlla bu baax a yi Mansour Papa Ndaw ñoom Latti ñoom Soogi ñoom ñëpp Roxaya Njaay ñëpp maa ngi leen di mm-hmm. nuyu suñu papa l'international ñu koy nuyu moom it mu ngi noonu pasta jukka ndaw xam moom international la waaw waaw universel universel la moom it <laughs> góor gi ñu koy yàlla yàggal ko fi loolu tamit ak wér moom maire bi tout terrain la waaw tout terrain la c'est reparti euh, du côté euh, de Castor ah marem marem marem mu ndaw aussi ma koy nuyu xam nga moom sama chéri la. Gaajo moom mu ñuy nuyu depuis euh, depuis euh, le fils à à à Babi. ah Pape Gaajo le militaire de génération foot. l'expérimenté ah, Papa Gaajo nee na mu ngi lay ziar di ma nuyuwaale suñu doom la sama jarbaat la. Euh, pa Gaajo Seynabou. Mhm. c'est un militaire polyvalent. trop voilà c'est ça c'est un militaire polyvalent qui peut jouer devant la défense qui peut jouer à droite comme à gauche qui mhm. peut jouer aussi. à comme à milieu offensif. derrière les attaquants mooy génn ak Massayer Faye. waaw dañ leen di noppal. waaw dañ leen di noppal def nañ essentiel bi. waaw def nañ essentiel ñoom ñaar parce que ñoom ñaar ñoo dugal. Mhm. donc def nañ essentiel bi. donc dañ leen di yóbbu au repos papa ñu lay nuyu di wax bonne continuation. xale boobu dina am leneen lu. dina am euh, dina non non dina li mu am lu ko raw dina ko am. yàlla nga am. lu kawe sa njort amiin amiin sa yaay da koo liggéey. non et puis c'est un sa sa jeune homme. da koo liggéey Fama di ko ah, nuyu di ko jaajëfal. di nuyu seen waa kër muy. jàmbaat muy doom si Mame di Gadio. Mame Diké Mame Diké sama di leen jaajëfal ñoom ñu ngi ñuy seetaan. famille leen di nuyu la famille Gadio ñoom ñëpp ñu leen di nuyu famille football la famille football la. Mhm. mu ngi noonu. Mhm. am naa fa doom fa du fay Badou Faye papam maa moom papam maa papam suma jumeau la maa moom ñoo bokk benn année bu ñu judd ñoo bokk fu ñu judd déggoo maa papam daaw dafa ñoo bokk benn quartier bu ñu juddoo ñoo defandoo lépp suma en face mhm. dégg nga doomu papam suma seex la daaw dafa fay donc ñu koy nuyu di nuyu aussi euh, di ko nuyu bu baax a baax a baax merci Ablaye merci euh, ñun yéen yéen a tax ñu toog fii euh, seen euh, mbégte mooy suñu contentement kooku di Ablaye Sall nee na moom kontaan na ci Galaxy TV Sénégal ñu koy bëggee ñu koy bëgg bu baax ak ni ñuy bàyyee xel internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ah. loolu rek lañ fi am ndax ki lay suivre bàyyi temps am yëpp ah, concentré wu di la suivre di la wax wax yu baax kooku mënuloo ko fay remercier rek remercier ko rek nga mën donc ñu ngi leen di remercier encore de plus. Ablaye ñu ngi koy. Euh, suñu téléspectateurs yëpp ñi nga xam ne ñu ngi nii seetaal seetaan mention spéciale euh, ñi nga xam ne ce sont nos fidèles euh, téléspectateurs. El Hadj El Hadj tey gisuñu ko mais moom tamit daf ñuy suivre tout le temps Ibrahima Gueye jaajëf di la di la di la jaajëfal Ibrahima Gueye. diwoo woo nag euh, ñëpp ñi nga xam ne les ASC yi nga xam ne dañu dem en demi-finale euh, ñu ngi leen di xaar ci demi-finale bi euh, pour la couverture de vos rencontres sur la Galaxy TV Sénégal mën ngeen ñu contacter boo leen ñu contacter rek di ngeen am li ngeen li ngeen bëgg di ngeen am reportage bi nga xam ne moom ngeen soxla te seen image aussi euh, image doy waar di ngeen ko am. effectivement euh, donc euh, fii daal fi la lépp di xewee. fii ci Galaxy TV à Sénégal. avec ak Ron Ndiaye Alpha 6 ak Seynabou Ndaw. ah oui trio trio de choc bi donc Pa Moussa Ngom bu ñu koy nuyu aussi depuis Castor Pa Moussa Ngom maire Amidam Ñinga ah, famille Ñinga yëpp ñu leen di nuyu Pa Moussa Ngom di sunu pap vraiment di ñu and di and ak ñun depuis ci radio bi ba tay ci télé bi aussi pa Moussa Ngom ñukoy ñaanal yalla gudd fan bu and ak wër sunu papa ju baax joju maire ami dem di nga aussi ah papa ñom jagn mhm. mam jagn waaw ñom ñom bay doy leen di bëggé bu baax di contact ci ñom Mansour Ndiaye euh, depuis Castor. Ah, Marème mu ndaw ñu koy nuyu aussi Oustaz Marem. ñu koy nuyu aussi. Oustaz Marem. voilà Marème Mundaw sama chérie Coco. ñu noonu ñu koy nuyu sama maquilleuse bobo <laughs> Mariem. Eh, donc di nuyu Mansour eh, depuis Castor. ak famille Thiam ñoom Pape sama promo boobu. Ah, depuis Castor famille cham aussi ñu leen di nuyu depuis Castor. di famille Ba famille ñom Ousmane Ba. parce que soxnam xamna naa ne fi mu di Adja. mom mom Galaxy rek lay seetaan. Galaxy dal fi la lepp di xewé la di xewé ku bëgg image bu bu rafet. ñewal Galaxy Cheikh Ousmane ñu koy nuyu ku bëgg reportage bu tok ak Alpha 6 ak Akran Ndiaye euh, ñewal Galaxy TV Sénégal. Euh, donc, euh, ah, c'est reparti. Attention à cette balle. Il fait la passe. Attention. et à joué. Réduction euh, bien joué de la part du numéro 15 de l'équipe ah, olympique. Ah, bien joué. Qui a fait la passe à son capitaine Saliou Gueye. qui a assuré. Qui a mis en plan très simple. Olympique 1. Très simple à mettre. bëggu Thiaw bëggu Thiaw mu ngi ñaanal Alpha 6 wér gu yaram. ah mbëggu grand bëggu Thiaw grand bëggu. grand bëggu Thiaw moom xam nga moom mooy moom laa dañuy wax li may wax sa papa sànq laa koy wax. ak moom vraiment universel la suñu wax bi ñëwaat na. waaw mondial mbëggu Thiaw ñu ngi koy nuyu bu baax olympique. ñëw mu ngi ñëw mu ngi ñëw olympique ngay ñëw waxoon nañ te tey jii Castor bu fekkoon dugalul deuxième bi tey jii da doon am problème Il olympique y a un autre changement euh, qui se prépare euh, du côté euh, de Castor Bayal Malou cède sa place au numéro 13 Sidi Sidi jël na la place de Bayal attention ballon avec Carlos Bayal génn na ah Bayal dañ repos Attention balle, attention. Deux Attention du côté de l'Olympique. C'était bien joué de la part de la défense de l'Olympique. Attention. Amna passivité. Bayena bu mhm. joué Attention, récupération avec Bouba. Bien joué. Euh, Bouba. Bouba. Attention Bouba. L'arbitre en faveur de l'équipe de casse de Olympique de mhm. Bouba dafa jóge place am. A bouba dañ ko décalé dañ ko décalé côté côté côté droit fi bayal nekkoon moom lañ de lañ fa donc biñu ñu le numéro 13 moom mu dans l'axe central ngi voilà parce que aussi c'est un défenseur qui est polyvalent aussi c'est un polyvalent ah euh, oui un défenseur polyvalent qui peut jouer dans l'axe on joue aussi ici côté bi attention avec Olympique Ballon repoussé euh, par la défense de l'équipe de Castor. Récupération du côté de l'Olympique. Castor Djelad Balbi avec Malik. Malik euh, Moudjorko Zouma. Ah, Zouma Djorko et il y, a, un joueur toujours d'Ibril. L'homme du match euh, de, cet euh, de midi après Papa Ousmane. Ah oui. Pape Ousmane. C'est jeune homme Non, non, non, l'homme du, du, match. C'est Pape Ousmane. Ah, Pape Ousmane. Ah, Ousmane, il est excellent. <laughs> non, il est super, euh, ce, gars, ce garçon. C'est un, un, garçon à. vraiment, baron de Rio. Un garçon à Sénébou, bon, à il ne se réserve pas, à ah, dou hésiter, Dem au charbon. Ah, il est présent à, à Balle de Combaï il est présent à qui à deuxième panneau il est mobile il est technique Il ah, dafay euh, orienté euh, jeu bi ah, ba variation de jeu tantôt à gauche tantôt à droite. Manadef mhm. def comme manadef aussi à jeu mhm. donc vraiment c'est un jour un euh, milieu terrain complet. un milieu terrain complet en tout cas assez pour l'instant jusqu'à présent assez. c'est l'homme du match de cette ballon avec Carlos ballon avec Carlos qui ont de pousser attention la balle sort en touche en faveur de l'équipe de Castor. Euh, touche euh, pour Castor et c'est Carlos euh, qui va jouer la touche en faveur de son équipe. Attention, à cette balle avec Sidi. la balle, l'arbitre siffle une faute en faveur de l'équipe d'Olympique. C'est maintenant avec Serigne, Serigne Dem, Khalifa. Khalifa.

waaw waxante ne la ñuy seetaanee waaw waaw waaw asu ndaw ndaw sàndeene sàndeene al ba xëbalam du commande asu ñu ngi jaar c'est reparti avec Mali. Bien joué, bien joué, ça peut être la balle du troisième. Ça peut être, ça peut être intéressant. Repoussé euh, par la défense. Et ça sort en corner en faveur de l'équipe sort. Et repoussé intelligemment par le défenseur central. Voilà, par la défense de l'équipe. Parce que Boudialon n'en que troisième but parce qu'il y avait deux partenaires à, à, Unicorn, en, bonne, position si tu, fais de réparation. Et c'est parti. Donc c'était bien défendu. Carlos euh, qui va jouer euh, le, corner en faveur de son équipe. Euh, Carlos. L'expérimenté latéral gauche qui a très bon... Ah il a, un très bon pied gauche. Et c'est parti, centre. Attention à cette balle avec Malik, la tête sur la barre transversale des corps de l'équipe d'Olympique de Et c'est reparti avec le gardien de but de l'équipe d'Olympique. Malik de redresser Ibrahima. Ibrahima la balle, il fait la passe au niveau euh, de l'entrejeu. Récupération du côté de Castor euh, avec Sidi. Ballon avec Sidi, euh, dégagement euh, au niveau du rond central de l'âge. le gardien de but de l'équipe de Castor. Euh, Djibril Mbeknabalbi. il y a faute sifflée par l'arbitre central en faveur de l'équipe olympique de Missira. Ballon avec Olympique de Missira. Prince Euh, Papike Prince. Papike Prince borom euh, euh, GFTV. ñu koy ziar. la grande famille TV maa ngi lay nuyu di la jaajëfal depuis Kër njaayloo di nuyu aussi waa Kër Ndiaye Lo yëpp yi nga xam ne. ñun ñuy seetaan à travers. la galaxie Kër moom Sénégal. Ndiaye Lo moom ñun la ñuy topp. ñun rek la ñuy topp. waaw ma am fa sama benn suma doomu ndey suma xarit Ababacar jaa ma koy nuyu di nuyu waa këram yëpp soxnaam. di nous Ndayanta di nuyu aussi njabootam yëpp ñoom Faala ñoom ñëpp. di nuyu waa attention directement entre les mains de El directement entre les mains de hélage le gardien de but de l'équipe de Castor et c'était bien cadré. Ah euh, de la part de ce joueur de l'équipe d'Olympique de Misera. effectivement euh, mais en face d'un bon gardien. Olympique qui est très talentueux Olympique euh, ballon intercepté euh, par le numéro 15 de l'équipe d'Olympique attention à cette balle ballon repoussé par la défense de Castor ou euh, Olympique de attention à cette balle récupération de Malik. Carlos Carlos fait la passe mu jox ko Khalifa toujours avec Malik. l'arbitre siffle une faute en faveur de l'équipe de Castor et c'est Jouma qui a joué la faute c'est à rejouer Merci. Ah, depuis euh, depuis l'ASC euh, Jambar. Jambar Djambar nous pare ñoom seen demi-finale Paré pare demi-finale. Jambar moi ex attention cette balle. attention à cette balle. ballon repoussé euh, par la défense de l'équipe de Olympique. Nous voyons au niveau du rond central. C'est maintenant avec Zouma. Récupération avec Zouma. Zouma qui récupère la balle. Attention à cette, oh, balle. Et à Vraiment, vraiment, ce jour m'impressionne. Attention. Ah oui, ce jour m'impressionne, Nabou. C'est reparti avec Malik. Malik tu as Khalifa. Khalifa mu Tire, attention directement de l'équipe olympique de Misira. Bien joué, bien Khalifa, c'est cadré. Et Mohamed Ley. C'était bien cadré de la part de Khalifa le numéro 11 de l'équipe de Castor. est ah et euh, avec euh, l'équipe euh, de Olympique. Ballon repoussé par Hassan. Récupération par Malik. L'arbitre siffle une faute sur Malik Kawa, le numéro 8 de l'équipe de Castor. merci Ibrahima Gaye depuis Kermassar. Nous suivre depuis Kermassar. Ibrahima, depuis Kër Massar. ak waa Kër Massar waa ñu ngi leen di bëggee bu ah, ñoom tamit dañuy nuyu. ah way Bargny Mbao Dakar. la diaspora aussi kenn mhm. ñoom ñëpp ñun mhm. dañuy topp ñun dañu fa am comité. waaw ñëpp a la diaspora ñëpp ñun la ñuy bëgg. comité bi ne France. ñu leen di bëgg bu baax. merci euh, Iso euh, Ba Rio. Ibrahima. Ismaila Ba l'ancien numéro 10 de l'équipe de olympique nee na mu Ibrahima. Ibrahima. Ismaïla Ba Ismaïla Ba. l'ancien numéro 10 de l'Olympique. olympique B. Wow. donc Ismaila, ancien joueur ñu ngi kaa bëggee. nee na mu ngi depuis Espagne. Ismaïla depuis Espagne nee na mu fay c'était en 2007 2009. ancien numéro 10. numéro 10 en 2009 ah oui Ismaila, ñu ngi kaa nuyu. ñu ngi de nuyu du nuyu Espagne ak ñi fa nekkal ñëpp ah, Euh, merci Abdoulaye. Man depuis tout à l'heure Khalifa Khalifa c'est le nouveau recrue euh, de de de TFC. mais c'est Souleyman, le petit frère de, de Zouma. Le numéro 11, c'est Souleyman. Khalifa, cette année-ci, ça, il faut choisir euh, défendre les couleurs de Diallo jouer une belle match mais après signer signé. signer. FC un groupe professionnel c'est euh, une bonne performance euh, dans l'équipe euh, de FC. Ah, c'est un jeune joueur aussi. très très ah c'est un jeune joueur. très mais un attaquant qui est très rapide. voilà ah oui c'est un bon joueur. ah oui il joue comme Harry Kamara. merci Abdoulaye Vous Il joue Yakarne, Harry Kamara, Il Camara mais je connais c'est Souleymane. Khalifa c'est cette année-ci il a choisi les rouges et blancs de de Dialoré avant de signer dans l'équipe à, à pro à, de, FC. Donc, euh, Khalifa Baye est en Ligue. Voilà, c'est ça. Et c'est reparti. Carlos, c'est maintenant en possession de l'équipe olympique de Missira. Ballon en possession avec l'équipe de olympique voilà dañu ba paré match bo xamné yow bo match nulé arrangé wala da ngay tok match bo xamné fo nga gagner pour mën a qualifier euh, nga ni ko entamé première période bi dafa dess deuxième mi-temps bi aussi vraiment dañuy yéx bëgg match bi dañuy yéx dugg ci match bi mais buñu démarré woon. c'est ça. bu terminé buñ ko démarré woon. Mhm. olympique mënon na am leneen lu gën li mu am ci match bi. surtout. ah dañuy yéx a réagir. Assu nee na mu ngi lay nuyu Assu Ndaw. Assu. asu waaw maa ngi koy waaw asu maa ngi koy ziar lay nuyu nuyul ngi bu baax di ko bëgg lay nuyu bu baax maa ngi koy ziar bu baax di kontaan ci moom Baye Daouda ñu ngi lay ziar Baye Daouda euh, l'excellent défenseur ñu ngi lay nuyu euh, maam Diké ñu ngi lay nuyu. sama chéri koko nga xam ne ñu ngi ñuy suivre. à travers la Galaxy sama chéri la. TV Sénégal dama koy neexal. sa chéri la sama chéri la dama koy neexal maam Diké maam Diké dama koy neexal. sama sœuru la. et c'est La balle sort en touche en faveur de l'équipe de Castor. Et c'est euh, Suleiman qui va jouer euh, la touche en faveur de son équipe. Équipe, équipe président Babi ancien, ancien attaquant aussi. Mhm. Ancien attaquant et redoutable buteur euh, Babi Gadio. De Medjour, Coloban. Ah oui, de Colomban de Medjour. À Saltigué aussi. Voilà. À ah, Babi Jouena, à Saltigué. Il a fait les beaux jours de Medjour, ah, Babi Gadio. Jouena, Saltigué aussi. Euh, xam nga xam nga Babi bi muy joué Saltigué dafa dafa nekk xale de même que Colobane. bi muy joué Saltigué dafa nekk xale joué ndoog ay mag. en mhm. ah, fait joué ndoog ay mag ay anciens. maa ngi Cissé di leen waa kër maam depuis Colobane maa ngi leen di nuyu di leen ziar xale yi ñoom uh, Yaxara ñoom uh, Soumaya Nday Roxaya yéen ñëpp joué bien joué bien attention cette balle attention cette balle belle couverture de la défense de l'équipe euh, olympique ah, ah c'est défenseur de son numéro 14 ah oui ah, il est il est énorme bien joué de la part de Moussa Diagne dans cette euh, deuxième période waaw la défense de de Olympique bien joué bien joué bien joué bien joué attention l'arbitre ne dit rien néna dara amul ballon repoussé par le gardien de l'équipe olympique de Misira C'était bien joué de la part du gardien de l'équipe. Ah non, il est présent, il est chaud ce gardien de but. Ah oui, il est chaud ce gardien de but de, de Ibou Gueye ñu ngi koy jaajëfal depuis Colobane mu ñuy suivre à travers la Galaxy TV à Sénégal. attaquant yi fii lañ mënantee nag seen attaquant yi fii lañ mënantee dugal bii. surtout voilà bal kenn du ko dóor noonu rek. dangay da ngay xool camp yi met mètre 32 la góol bi fi muy occupé du bari am na premier poteau am na deuxième da ngay xool fi gën a fi fi góol bi gën a sori nga nga nga dugal foofu ballon bi sa à dire ay camp dañ koy paas mais doo ñëw dóor mu dal ci kaw góol bi foofu la attaquant yi à rawante. Ballon repoussé par la défense de l'équipe de Castor. Attention à cette balle, l'arbitre ne dit rien. Nenadara Amul. Amoul, Zouma récupère la balle, euh, pousse. Récupération du côté de l'Olympique. Attention à cette balle, attention. Attention à cette balle de l'Olympique de Missira. Attention, directement entre les mains de Elage. Euh, toujours avec Elage, le gardien de but de l'équipe de Castor. Kan Et c'est la fin de cette rencontre de ce soir. Euh, l'équipe L'équipe du olympique, olympique est éliminée. Ah oui. Euh, c'est Castor qui va, aller en demi-finale avec 6 points. Ah, olympique avec 3 points et Diamondo euh, Diamono avec 0 euh, points Pour le moment, Dal, pour le mais actuellement, c'est Castor et Asek Nangundao qui seront en demi-finale dans cette poule. Nous sommes qualifiés 6 matchs, 90 minutes à carré de jeu. Vous football. Euh, lii mën naa jeex mais partie administration day am. waaw administrative day am si football. Mhm. donc pour l' instant ni mu jeexee nii si 90 minutes yi. Mhm. ak arrêt de jeu yi. Mhm. Euh, Castor est premier. avec 9 points et quel que soit le sort de Assec sur son match entre Diamano et c'est Assec. moom la moom la moom moom moom moom laa wax xam nga xam nga xam nga kii. Euh, non, euh, même vous les dañ dindi match boobu. te ASEC ah, qualifié parce que ASEC gagné woon. loolu laa wax dama né le sort de ah, ah, donc il va il va se qualifier. voilà donc euh, c'est c'est c'est qui est premier avec 9 points. ASEC est deuxième avec 6 points parce qu'il a gagné un Olympique ba pare passé bu fekkente ne jox nañ ko ci 3 points 6 points am donc mooy deuxième à derrière euh, ASEC donc nag mu nekk ay demi-finale yoo xam ne Seynabou Diouf ay demi-finale yu doy ci zone bi. Ah demi-finale yu ñoo nar am ci ci ci zone merci Seni euh, Diop euh, dit Alves euh, depuis Allemagne ancien joueur de Guy et de TFC 2011 2012 12 Galaxy ñoo fi direct merci beaucoup Alves waa Seni mort Seni Diop ah, Alves depuis Allemagne Daniel Alves voilà c'est ça nee na oh, joué na Guy joué na TFC Daniel Alves ñu koy bëggee ñu koy nuyu depuis Espagne le baron de Rio il me suit depuis la le Nicaragua ah Nicaragua mon, moom moom li mu ñu envoyé le mieux donc à travers euh, la galaxie euh, TV euh, Sénégal et c'est la fin de cette rencontre entre l'équipe de Castor et l'équipe de Olympique de Misera donc mon nañu Castor est en demi-finale et l'équipe de ASEC Ndargou Ndaw donc ñu en direct

donc euh, ci ci Arafat tudé ko papu Samba Kour Cissé Pape Doudou Cissé mom lañu tudé académie bi. Mhm. donc euh, euh, ñu koy ñuy nuyu coach Mbaye Ndoye bu baaxa baaxa baaxa a baax di kontaan ci mom di rafetlu liggéey bi muy liggéey ci xalé yi mom aussi mu ngi rafetlu suñu liggéey. wa Moussa Ndiaye aussi depuis depuis ASEC Ndargu Ndaw mu ngi and ak ñun mu ñuy suivre. Mhm. ah depuis

ñom Jalooré aussi ñom ño fa nek comme mhm. comme comme entraîneur adjoint ak ak di accompagner ki nga xamné moy euh, coach Tafa ñu leen di nuyu di nuyu waa Jalooré yëpp di rafetlu seen liggéey ñom ñu ngi rafetlu suñu liggéey bu baax a seen ah, merci beaucoup Akran Ndiaye donc euh, fi lañ leen euh, tàggoo ba suba inshallah allah si seen yenen rencontre yi nga xamné dañ koy amal fii deux demi-finales entre l'équipe de Koloban et l'équipe de Djorgo Montagne ak de Cité Gabon et l'équipe de euh, Renaissance Mam Mam Mamsiré donc ñu ngi leen di dig daje ba stade Ngalandou même heure même fréquence merci à la régie à vous l'antenne